Les de la Cour. Urgent, urgent, Macky a été pris la main dans le sac les, documents classés secret défense ont futé. et sont aujourd'hui à notre disposition. Je vais vous mettre une vidéo, vous allez écouter. Mais on nous apprend, également que Maki lui a été localisé à Guinée-Bissau, précisément à Bissau. Avec, un euh, Ambalo, on est la vie. Urgent, urgent, urgent, urgent, Macky Sall a été pris de la main dans le sac. Les, des documents classés secret défense ont fuité et sont aujourd'hui à notre disposition. Je vais vous mettre une vidéo, vous allez écouter. Mais on nous apprend, on nous apprend également que Maki lui-même a été localisé en Guinée-Bissau, précisément à Bissau, avec, avec euh, un Ambalo. On regarde la vidéo et puis on est parti. À l'endroit de la communauté internationale, nous avons entendu le ministre de l'Intérieur sénégalais, Antoine Diom, dire qu'il y a des forces occultes. Nous avons également entendu certaines autorités de la police nationale sénégalaise dire qu'il y avait des étrangers qui possédaient des armes, de même la police ne possède pas. Nous avons considéré que ce qu'ils ont dit, au regard des images que nous avons tous vues à travers les réseaux sociaux, que ce qu'il a dit, ou bien ce que ces autorités ont dit, c'est faux et que c'est des mensonges. Mais nous n'allons pas nous limiter seulement à vous dire que ce qu'ils ont dit, c'est faux, car ceux qui ont des armes automatique et que nous avons vu, ce sont non seulement des Sénégalais, mais ce sont les nervis à eux. Et nous allons même vous dire la provenance de ces armes. Ce que vous êtes en train de voir dans votre écran est une facture d'achat d'armes de l'État du Sénégal. Nous allons y revenir. Cette facture d'achat du 30 septembre 2022 à Saint-Pétersbourg, en Russie. Vous avez vu hein, ce qui est écrit dans ce document-là, ce, ce document doit être envoyé au MD de qui se trouve au port autonome de Dakar. Nous allons vous montrer ce qu'ils ont acheté comme étant des munitions. Même si le document est en anglais, facilement vous allez voir. Ce que vous êtes train de voir comme ça, consigné, vous voyez Presidency of the Republic of Sénégal »« avenue de Poussé à Senghor, 04026 Dakar, Sénégal. Enfin, uh-huh. notify adresse, l'adresse de livraison et le palais présidentiel de la République du Sénégal, avenue de Poussé à Senghor, 04026 Dakar, Sénégal. Maintenant, la grande question est qu'est-ce qui a été acheté à Saint-Pétersbourg et qui a été acheminé au autonome de Dakar euh, au palais présidentiel. De quoi présidentiel. D'après le document ah. que vous êtes en train de voir, uh-huh. le 30 septembre 2022, l'État du Sénégal, en tout cas le palais présidentiel, a fait convoyer à travers des conteneurs de 27 palettes, de 22 palettes pour consulter un tout sans palette de munitions de chasse et de munitions de pistolet. La grande question, les armes que nous avons vues chez les miotis de ce régime-là, c'était des armes automatiques, des armes de chasse et des armes de pistolet, destinées au palais présidentiel de 30 septembre 2022. Est-ce que le palais présidentiel a vocation à acheter des armes Ça, tout le monde sait que le palais présidentiel n'a pas cette vocation-là. Et pourtant, nous avons vu, comme vous le voyez vous tous, ces documents-là qui démontrent encore une fois de plus que le palais présidentiel a acheté des armes, euh, des munitions à Saint-Pétersbourg le 30 septembre 2022. Ça, nous l'avons vu. Mais il y a pire. Nous allons vous montrer. Ce que vous voyez là, c'est que c'est des munitions achetées également qui proviennent de l'Israël et la destination c'est le palais présidentiel. Vous venez de voir l'autorisation d'enlèvement provisoire avec les cachets de la division des douanes de Dakar, cachets des douanes, cachets de transit transport logistique, cachets également de la République du Sénégal avec la direction générale des douanes. Tout cela, encore une fois de plus, montre que des achats de munitions ont été faits par le palais présidentiel. C'est ça qui interpelle Comment peut-on acheter des munitions qui viennent du Sénégal et qu'on nous dise que le destinataire, la présidentielle Ça, c'est ces achats-là que je viens de vous montrer parce que le 30 septembre 2022, le partenaire normalement a quitté Saint-Pétersbourg et est arrivé à Dakar vers le fin octobre 2022, c'est-à-dire 20 jours après, le conteneur est arrivé avec ses palettes remplies de munitions. Ah, ah. Dicky Watch a joué également son rôle parce que c'est Dicky qui a servi euh, à travers l'IPSA, vous avez vu les transferts. Ce transfert-là a été fait à quelle date C'était euh, le 24 octobre 2022, c'est-à-dire quatre jours après l'arrivée du conteneur. Vous avez vu également ici, on nous dit que ce sont des cartouches. Vous voyez, cartouches de 21,416 tonnes, cartouches de 21,416 tonnes. Donc, ils ont au moins amené cinq conteneurs dont les quatre mesurent 21,416 tonnes et le 18,281 tonnes. Ça, nous l'avons vu, ça s'est fait à travers Polytrans qui a assuré le transport. Bonsoir les gars. naturellement, a assuré le déchargement avec le transit et la défense. Ça, c'est les armes que Macky Sall a achetées, 5 hein. conteneurs. Vous avez à travers ce document, toujours, la liste des camions qui ont transporté les conteneurs du port autonome de vers leur destination à travers les camions de Vous avez vu les numéros de camions. Si vous voulez vérifier aa ah, ah, aa ah, e c 0727D, e Si vous vérifiez tout cela, vous allez vous rendre compte que ce sont des camions qui appartiennent à Et vous avez vu également les numéros de des en tout cas des personnes qui, sont chargées de les convoyer. Ce sont ces camions-là qui vont convoyer les conteneurs chargés de palettes de munitions. Ça également, il fallait pour le Les transferts à, à la société générale, c'était oui. le 24 octobre également, les transferts d'argent. Ces transferts-là ne sont pas les transferts d'achat des, des, Ce sont les transferts des services rendus par le temps, à partir du port autonome de la jusqu'au jusqu'au voyage. Là également, fait du virement fait par BBC Consulting Services. Vous avez vu tout cela à travers du bureau. Donc, qu'est-ce qu'on voulait vous dire Que les armes que vous êtes en train de voir au Sénégal, de la communauté internationale, ce que l'on vous a dit, ce que la police vous a dit, ce que Antoine vous a dit, ce sont des mensonges. S'il y a des munitions, s'il y a des armes qui sont entrées au Sénégal, c'est entré au Sénégal à partir du 20 octobre 2022, convoyé depuis Saint-Pétersbourg, destination à les présidentielles de la République du Sénégal, alors que les palais présidentiel n'a pas vocation à acheter des armes. Comment peut-on expliquer ces achats-là Raison pour laquelle nous considérons par déduction que ceux qui se trouvent aujourd'hui au Sénégal, en pays avec des armes qui peuvent tuer des centaines, voire des milliers de Sénégalais, ces armes-là ont été entrées au Sénégal par le palais présidentiel. Et voici les preuves que nous venons de vous montrer. mbokk yi ngeen ñi nga xamante ne yéen a seetaan écran yi yi yëpp bëggoon a wax rek gis nañu ki nga xamante ne moom mooy euh, le ministre de l'intérieur vous avez écouté et vous avez entendu qu'en réalité, Macky Sall a acheté des armes à Saint-Pétersbourg, en Russie, contre son peuple. Le palais présidentiel, normalement, n'a pas vocation à acheter des armes. C'est le ministère de la Défense. Ça, c'est très important. Et compris les gens qui critiquent Macky Sall, ils ont des maisons à Dakar. Et Macky Sall, ils hein. de l'argent. Et je suis témoin. Mais c'est normal. Bah, que des fois, on peut faire des choses. Mais je vais vous dire une chose. il n'y a, aucune institution de la sous-région où je passe qui ne me dit pas Ah, ton frère a appelé ici pour nous. Le président français, quand on a parlé, il m'a dit ici, on a commencé à entendre ton nom avant que vous soyez président de la République. Parce que votre frère pakistan nous a bien parlé, bien de vous.

yéen ñëpp di rafetlu seen teewaay di leen ñaan ngeen partagé live bi ngeen like ko surtout balaa ñu koy dagg da ngeen di jëndee kër yi mooy protéger ko ak ak like euh, live bi balaa ñu koy dagg donc di sant leen gërëm di rafetlu ci seen taxawaay di leen jaajëf ci liggéey bi donc euh, dañuy ñëw rek continuer commencer liggéey bi di wax ne euh, seule la lutte libère waaye une minute ma ñëw.

Euh, di ñaanal kilifa diine yi nga xam ne ñu ngi yëkkati seen kaddu ci kaw euh, saa yu askan bi yuuxoo ñu taxaw leen ñooñu ñu ngi leen di ñaanal yal na leen yàlla fay euh, dëgëral seen taxawaay mais di sant activistes yëpp ak di sant jeunesse bi les patriotes bépp sénégalais bu jóg taxaw pour xeex pour réewum patriote nga ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen féliciter.

Euh, c'est extraordinaire euh, ci taxaway bi nga xam mom le euh jeunesse Sénégal taxaw donc euh, di ñaanal le président Ousmane Sonko yalla na ko yalla may wër gu yaram yàlla sàmm ko Yalla musal ko ci pexam non ak say say. waaye yalla musal Sénégal ci pexam non, ak Say. Euh di wax ne le combat continue ñun objectif lañu am objectif boy il faut que ñuy xeex ba Macky Sall jóge parce que ñun suñu gëm suñu philosophie mooy tant que Macky Sall mi Sénégal Sénégal du am jamm du ñu am paix jamm du am dal du am da danañu xeex ak moom danañu taal li ñu mëna tal da lañ ko tal lu ñu mën a toj danañ ko toj lepp lu ñu mën paralyser économie def ko pour paralyser économie dinañ ko paralyser parce que tout simplement il faut que Macky Sall jóge fii ñun loolu moy suñu objectif bi léegi ñi bëgg dem pacifique ñom nañ def pacifique waaw ñun dugguñu ci ay politiciens yoy quoi ñun nous sommes des révolutionnaires quoi ñun ay révolutionnaires lañu ñun duñu ay ay euh, politiciens ñi bëgg pacifique dem na ngeen pacifique nangul nañ lañ ko mais nangul lañu tamit suñu révolution quoi parce que ñun il faut que objectif bi ñu am mooy il faut que Macky Sall jóge fii ñun liggéentewuñu ay audience ak xalif kilifa kër diine ak kilifa diiné bu mu munta dekk suñu nekku ci quoi ñun ça ne nous intéresse pas ñun lu ñu intéressé mooy Sénégal Sénégal bi lu ñu intéresse moy Macky Sall na dégager ci palais bi mu def régime bi na fi jógee quoi parce que par A ou B régime bi baxul du régime bu ñuy bax criminel assassin reykatu nit kenn du ko tek ci bop rew motax suma su ñi naan négociation fi way pacifique pacifique pacification ak pacifique da ngeen koy sëq ak ki nga xamné c'est un démocrate il est humain nit la amna xel am na yërmande deret nit mooy daw ci yaramam du huile moteur pacification ak pacifique da nga koy wax ak nit koo xam ne am na dëgg-dëgg am na dëggin am na considération ci réew mi respecté na institution yi respecté na sénégalais yi ragal na yàlla jub na donte nit matul waaye ragal na yàlla jum ragal na yàlla te jub na mu ngi def kéemtulaay kattanam pour pour atte dëgg taxaw ci dëgg kooku pacification day am mm, mm, pacifique parce que dès le nid day déraillé quoi on peut comprendre mais on wax fi pacification euh, euh, euh, ci jamono bi nga xamné ne yow kii nekk ci rew mi c'est pas un démocrate c'est un dictateur un criminel un apprenti dictateur mo fi nek moy Macky qui n'a pas de vergogne il n'a pas de cerveau c'est un monstre il n'est pas humain mom day rey day rey day sàcc day fen c'est ça le problème du Sénégal façon il faut le chercher du pouvoir c'est un Pinochet biche Pinochet biche Pinochet sale Pinochet sale mon écrit. Demain, ci parce que nee chaque fois que nous avons di gis toj toj nous di dégâts les bonnes institutions institution de justice de armée

Euh, stade euh, comme arena bobu ñu dem dóor fa yeneen stock yi yeneen stock yi ñu yóbbu ko pale pale tey anamu gis nga nit nguur euh, régime buy jeex régime buy jeex loolu neub mu feeñ xam nga ñom bu ñu def sen toj ji dem di jënd juroom conteneur armement andi ko Dakar jënd ko Russie andi ko Dakar ci marché bu noir bi parce que bu doon dañ ko waxoon Poutine Poutine bu doon Poutine yegg na ni armée du ñëw parce que Poutine mi ngi xool naka lay téegale moom Poutine ah mi ngi xool naka lay téegale ndey Macky Sall kon Poutine bu yëgoon lii armée du ñëw du du am seulement marché noir bi rek ay ñu lañu quoi ci marché noir bi lañ koy jëndee oui. allo Père. waaw. ça waaw maa ngi ci maa ngi ci direct bi de ah? waaw yaa ngi ci direct bi de mais doo doo maa ngi doon exposé pareegu ma quoi. waaw waaw yow si li nga doon wax li nga wax nii sax billahi wallahi taala depuis si suba ba léegi maa ngi ci doon xalaat barki alquran. waaw waaw ci ci loolu laa nekk ci loolu laa nekk maa ngi ci exposition bi <laughs> xanaa yaram bee tàng rek amul problème waaw amul problème léegi waxal ba pare amul maa ngi ci amul problème ba pare ma dem ma ma ma appelé waat. waaw d'accord loolu la quoi maa ngi ci exposition bi. ok. Mhm. d'accord alors Poutine bu ko yëgoon Poutine su yëgoon loolu du ñu jënd armée fof? parce que Russie lañ ko jënd mais xam ngeen ak guerre Ukraine bi ak nu mu tàngeen ni mafia bi day marché noir bi day am moo tax union euh, euh, union européen ak États-Unis armes yi bëri ñu dóor Ukraine gars yi dañ ko saax saaxee marché dealer yi ci marché noir bi dañ koy jël tël mu dem donc c'est la prolifération des armes parce que guerre il am day am trafiquants dañuy les marchands d'armes là voilà dañuy taxaw donc faut lañ dem def un deal jël suñu première institution la clé de voûte des institutions présidence de la république jënd ay armes ay fetal pour lan pour aar sénégalais de ak sénégal mais pour ray sénégalais comme ñu nekk di sénégalais di dóor bal ñi daalu nga lañ armée armée sénégal tay deug feeñ na quoi xam nga yegg nañ leen quoi léegi ñu ngi xol quelle sera la réaction de l'armée sénégalaise face à ce ce délit ce ce euh, cette trahison haute trahison la qui court de la justice haute trahison la ñu yóbbu Macky Sall jugé ko haute trahison parce que li présidence amul prérogative pour jënd ay ay fétal. président de la république présidence amoul prérogative pour jënd fetal armée yoy dañ ko jënd eh bien 45 milliards yi ngeen Abdou Karim ministre de l'environnement armes yoy ñoo nekk ni fetel yoy ñoo nekk ok merci merci merci Galsen je vais le je vais il regarder donc un sénégalais Antoine Diom sen yumi muy fen xam nga wax na len fi ma len leen du tepp dom ci beut le plus gros menteur le plus grand menteur moy Macky Sall le plus grand et gros menteur de l'histoire politique du Sénégal c'est Macky Sall kon Macky Sall buy fen ay ministres yeb dañuy fen ànd ak par force dañuy fen ay gendarme mom commandement gendarmerie bi day fen commandement police bi dañuy dañuy fen donc suq yëpp ay fen ba ci ay militants dañuy fen parce que c'est un patron 24. la kéwél doute tëb du but. Il s'il y a un père de famille dans la famille qui est un plus grand menteur toute la famille devient des menteurs c'est ça aujourd'hui Mon moo fait dafa il mi ngi daw fu ne Touba fii yeeg le fii yeeg kër répétitif ay nous fii fi négocier Nous on n'arrêtera pas parce que nous avons un état criminel un état bandit qui tue les citoyens sénégalais Makissal Sall tu à 53 cadavres assassinats 53 assassinats Nous avons fait 49 fois da ngeen dofana, personnes qui ont été 4 personnes qui ont abattre sans compter le rappeur bi bi ñu for euh, euh donc nous 54 Macky est à 54 assassinats régime

douanier dossier bi lu fuite da ko secret d'état <laughs> am na ay patriotes douanier fa nek de soit douane lay les wala ci présidence mom fi ko sénégalais dañu paré ci les sénégalais ont fini les sénégalais ont fini ce régime de dee te ku lay wax ku bu bëgg na la gëm na la nga nga parce que bu Dieu m'a imposé ben tu ne fais qu'amplifier la situation et compliquer la situation parce que tu seras pas ici en 2024 Donc, fi que sous estimé xam sous Antoine toi tu t'en fous tu tu les as donné moyen qu'il se débrouille Même s'il faut tuer les Sénégalais, il n'a qu'à tuer les Sénégalais et il n'y aura pas d'enquête. Parce qu'il y avait les 14 morts du mois de, euh, du mois de mars et il n'y a pas d'enquête. Oui, à ton niveau, il n'y a pas d'enquête. Mais sur le plan international, il y a, des enquêtes. Que toi, tu t'en fous, quoi. Nous avons entendu tes, ministres dire que le pape Malik, nous, le ministre de la euh, Jeunesse, dire que oui, il faut tuer, il faut, il va, il faut, nous allons quitter à Macky euh, tuer les Sénégalais pour rester ici. Ça, c'est le discours de ton ministre, Pape Malik le ministre de la Jeunesse. Sek qu'est-ce qu'il a dit Il faut que Macky Sall tue 90% des Sénégalais. Il faut que Macky les tue pour que Macky puisse rester ici, au pouvoir. Ça, nous l'avons entendu, Jérémy Sek, le journaliste. C'est ce qu'il a dit. Donc c'est toi, Pape Allez à confirmer ce que tu as dit. Donc toi, Macky Sall, dans tout, avec tout ce que les Sénégalais ont fait, alors ton objectif c'est quoi C'est tuer les Sénégalais pour rester par force. Tu es très impoli, indiscipliné. Oui, le troisième mandat, euh, il, faut, il faut me demander, Bichabili l'art, qui Menyan, Kendo fi quatre Nyan criminel. Nyan, Togal Nihal, reste là, attendre. Togal Nyan, le quoi fa ngay lambar lambari di dem ci kilifa diine ñun nous leen on s'en fout de ces gens là topato ñu fi ben kilifa xam yow ni ngay ci réew mi bayyi suñu réew quoi ñun lañ taxo mbokk donc motax yeen ñepp ñu tok naan Sénégal do leen jënd xex di ngeen jënd de wallahi di mu neex mu di di ngeen jënd di ngeen jënd par force xeex parce que hypocrisie bi nga xam ne certains sénégalais moom la ñu am ay opportuniste la ay hypocrite booy di xeex ngeen di taal seen oto di liggéey doo leen liggéey dañu bëgg mu leer pour parler amu fi te nga bàyyi Ousmane Sonko tout tranquille parce que arrêté ñi nga yónni ci moom Macky Sall bàyyil ñi nga yónni ci Ousmane arrêté ko ñaata ko ñaata nit nga foofu ñaata délégation nga Ousmane Sonko wax leen leen wax sa def def lu def askal def lu def mais réew mi fii non barke Nabil Moustapha Makissal, tu n'as pas des couilles nous on a des couilles dinañ la on ne ay ñun ay xuur la yor quoi ne recule pas ñun ak xeex ba dernière même bu doon benn benn benn souffle des dañuy parce que tu partiras wallahi lu la jaral pour nga toog Sénégal jaral nañu pour nga jóge fi fi ah. parce que sinon le sera le pays là kaw la jëm kaw fii xeex rek fii hypocrisie amu fi ñun soxlaw ñu pour parler ñun soxla ñu pacification ñu soxla ñu dialogue parce que yag na leen wax criminel kenn du dialoguer ak moom dictateur kenn du dialoguer ak moom kat kenn du dialoguer ak moom kat kenn du dialoguer ak moom yéen amu leen un démocrate ci bopp Sénégal yéen politiciens ki ngeen am c'est un dictateur faalawul Sénégal faalawul institution yoonam nekkul ci loi respecté wul kenn sénégalais il s'adresse d'une façon arrogance insolence au peuple sénégalais et c'est ça le problème de Macky c'est ça alors vous restez là à parler de quoi oui faites ce que vous voulez mais laissez-nous aussi dans notre droit de résistance Donnez-moi am oui oui on vous respecte Allez-y faire votre marche pacifique. Mais laissez-nous aussi notre droit de résistance. Parce que la résistance est dans la constitution sénégalaise. Ben, deuxièmement ce ngay est da nga ne da sénégalais parce que parce que tabaski sénégalais attention président Ousmane Sonko comme ça bien tabaski mais jàpp ko moy toj nañ sen cottu ndey yéen pour yéen lepp la Macky Sall li nga tabax yeb day feeñ fi moy déclen ñun ci la ñuy xaar déclencher rek <coughs> ñi def Sénégal dom dom ça sera du jamais vu du da ngeen ne da ngeen xaar be <coughs> préparation tabaski jot ben xaar du dugg ci xaar tabaski fii ren dans l'histoire politique du histoire du Sénégal tabaski kenn du am xar ñu bëri duñ tabaski waaw kooku mo boye ba nga xam ko ñu bëri duñ tabaski fi li ñu tabaski de té 24 heures sur 24 heures ñi ngi veillé ci Ousmane Sonko karawam nga laal ko rek moy Sénégal def nañ ko doom on va passer à la vitesse supérieure pour mu leer yow yaa ngi am problème ak say nervis say police jënd fen une police jeune jënd fen c'est-à-dire réew mi moo nëpp justice bi fen procureur yi fen ñëpp fen tout le monde voilà gars moun mun ngeen woote quoi oui Allô, salam alaykoum. maaleykum salam. oui grand débat je ngi en direct hein? waaw waaye yow ñuy dégg naa xam nga maanaam seen armes yi Macky Sall jënd yooyu yëpp buñ ci basé wu nañ jël cocktail molotov kat town bi waaw waaw parce que xam nga ma parce que parce que fi mu toll nii comme que dañuy aay xam nga bon maanaam ñu jaay ay essence ci butéel ak yooyu noonu. Mhm. patriote yi xalal nuñ luyande ay camion duy ko plein ba mu fees yàlla buñ paree jël butéelu ba litre yi xam nga. ñett ko ba mu set wecc defar day suñuy cocktail molotov kat nday mag Macky mu jóge nday ci temps bi Mm-hmm. waaw yow di ñu jéem a amerde te xalal pro bu mu déglu benn kilifa diine bu mu déglu benn kilifa diine ku ko woo bu mu ko jël bu mu ñu xam nga fii la ñuy waaw yow bu ñu sonal bu ñu déglu benn kilifa diine dégluwuñ kenn kenn lañ dégluwut laa la waxante ni parce que instant bi Macky dafa jaaxle dafa xam nga dafa dafa dafa dafa dafa jàq fi mu moo tax muy wër parce que xam nga boo soo amoon lu ko gën a ba tey day génn temps bi day génn Sénégal lu toog Sénégal mais moom xamul sax la moo tax xam nga guerre bi fekk kon day biir Sénégal. bii moom dafa colle danañ dëgg ndeyam. Mhm. waaw ok merci beaucoup waaye Daba xam man sama xol moo jeex ko merci beaucoup ok allez alors ñu rey mel ni ay weñ. dóor bal jël ay navire jël oto ak jël oto oto. jël oto oto oto yi nga xam ne moom la lay UNICEF jox chargé ci ay ay nervis dem di dóor sénégalais yi ah dem di rey sénégalais yooyu yëpp ñu ko fi gis quand hmm? waaw ah, waaw. Hmm? oui maa ngi ziar. waa ñu ngi nangu ziar jàmbaar. Ah? waaw waaw man euh, dinaa d'abord man dama la wax nii gis nga Ousmane euh, président Ousmane Sonko ah. blocus bi ñu def ci këram c'est pas normal hmm. gars yi dañoo war a jug xeex ñu dindi ko. est-ce que blocus bi mi ngi fa. blocus bi je pense que ma nga fa ba léegi. parce que am na ñu ma ne blocus bi nekku fa ci kër Ousmane ay gars yi ñoo fa taxaw ay gendarme ñoo fa taxaw mais blocus nekku fa c'est-à-dire bloqué na peut-être. mais déjà côté côté góor gi ak yooyu moo fa nekk. mais mais même ay gendarme sax waruñu fa taxaw. mais war nañ ko garder wa waaw non attention.

waaw mais loolu donc patriote yi ñoo war a patriote yi ñoo war a taxaw ñu xeex ko man su ma di que ni dèjà ñun dañoo war a xool ci waa Ziguinchor ñooñu rek dèjà ay référence nañu <coughs> dañoo war a xool ñoom si ñoom au moins ñu jël exemple ci ñoom ñoom xeex bi ñu def ñun ñu def ko mhm. dèjà dèjà boo xoolee parcelle parcelle au moins xanaa war nga fa war nga fa mën a génne cent jeunes yoo xamante ni pare nañu pour fight mhm. waaye au moins mën nga fa am cent cinquante Pikine cent cinquante <coughs> Yoff ak ak ak Colobane Kër Massar déjà côté yooyu foofu bu ñu amee ay cellules de résistance yu taxaw. ñu mhm. joxe même heure. Mhm. joxe même heure préparé suñuy cocktail molotov yu baax. Mhm. même heure ñu joxe même heure kiti kër góor gi. bu ñëwee foofu gendarme bu fi taxaw dañ ko dañ koy mokk jëlee ko. futti ko mu set. donc man pour man question d' organisation la bu ñu organiser ma dama nekkul Sénégal mais <clears throat> mais loolu bu ma nekkoon Sénégal man jaral na ma ma dem. dem parcelle géejawaay Pikine jéem ñu taxawal ay cellule de résistance wut ay jeunes ñu taxaw yoo xam ne pare nañ pour xeex dafa suñuy cocktail molotov mu nemee kër góor gi gendarme buñ fa fekk du fa du fa traîner waat mhm. donc parce que président Ousmane Sonko dafa war a reprendre ay activités am waruñu ko war sa mën a ñu ko téye foofu rek waaw loolu même bu fa blocus amul moom instant bi loolu génn doxee ay soxlaam loolu loolu du yoon loolu du yoon mais loolu jeunes yi ñoo koy engagement bi ñoo koy jóg oui ñoo ñoo engagement des jeunes lolu mom moom jeunesse bi la ñoo koy sur place organisation la laaj hmm? organisation la laaj voilà donc mu nekk un défi il faut que mu nekk défi il hmm. faut que jeunes yi ñun dañu am défi bu ñu war relever dañ koy relever loolu la

jëlee ba policiers yi gendarme yi mën a kan yi nekk xam nga ni man Sénégal léegi dañu may jaaxal quoi boo demee ba police ak gendarme di di di di duul. Mhm. non dëkk boobu dëkk boobu dëkk boobu dañ ma jaaxal na ma léegi quoi. beneen aussi il faut que il faut que ñu gëm ñu ñun jeunesse mën mën nañu dégager Macky Sall ci palais te loolu loolu tamit dañ ko gëmagul ba léegi man loolu laa gis dañ dañ ko gëmagul mais Macky Sall mën nañ ko jëlee palais élection yi bu du du ko fi fekk du ko fi fekk. Mhm. mais mais loolu ñun loolu ñun dañ gëmmagul gëmagul dañ ko defee gëm mais gars yi bu ñu taxawee Macky Sall dañ koy jëlee pal mm-hmm. parce que Macky du démissionné bu dee ñuy xaar ci moom bu démissionné du démissionné parce que Macky du du kuy démissionné. non moom da nga koy fekk da koy fekk si ndab li nga jàpp loxoom nokk ko mu jug nga diri ko génne ko mais doo du du mën a du démissionné noonu. Mm-hmm. waaw baadoola la. Mm-hmm. waaw ba pare beneen bi mooy dañoo war a bloqué économie bi.

Tranquilo? Allô? oui. waaw yaa ngi may dégg bu baax waaw allo. waaw waaw wala li ma bëggoon a expliquer ñaari choses rek laa bëgg a wax. Mhm. Eh, benn bi bu njëkk bi eh, mooy sénégalais yi. Euh, depuis fort longtemps une force de défense et de sécurité a nous n'avons pas des forces de sécurité et de défense amuñu gendarmerie depuis 2012 amuñu gendarmerie amuñu police mm-hmm. ay mm-hmm. des menteurs yoo xamante si bii nii diplômé la ñu am nous n'avons pas de police et de gendarmerie parce que lii njëkkoon na feeñ ci enquête gendarmerie euh, kaawu Sonko Adji Sarr fenn yi nii gendarmerie moo leen njëkk a fen ci rapport wu euh, monsieur Touré ah Omar euh, Seydina Omar Omar Touré gendarmerie moo ci njëkk a fen booy bi def rapport am def enquête am ñoom Moussa Fall ay supérieur jël ko changé ko n'est-ce pas wala loolu amuloon. waaw am na. ah. gendarmerie fan fan na leen kon ñun kan la ñuy fiyee ci kan la ñu war a am. Mhm. Euh, yaakaar. Mhm. bu fekkente ne gendarmerie day fen police ñëw daa fen gendarmerie. Mhm. dëkk boobu noonu naka lay jubee grand naka lay jubee. ministre de l'intérieur di fen. buñ la indi indilee procès fen la ci ba ba ba doyal teg ay feni dëkk munul munul continuer ci ay fen police Sénégal dañuy fen ci fen lañ ko fondé gendarmerie Sénégal ci ay fen lañ ko fondé dëkk boobu noonu nag kuy wax ne jub mën na fa am waxu loolu day wax lu la neex. Bas comment vas-tu basirou ça fait longtemps. yaa ngi dégg. Mhm. ces policiers là et ces gendarmes là devront avoir honte de ce qui s'est en train de passer. ñoom boo waxee ñu ne ñoom ay jàmbaar lañu yàgg nañ servir nangam nangam mais ñoom am ils n'ont pas ils de ce qui se passe ce qui de passer dans pays ñoom est-ce que rusuñu ñoom seen tenue yi ñuy sol est-ce que ñoom rusuñu ñoom instant bii nii d'être des des des des gendarmes ñoom wala de policiers est-ce que rusuñu ñoom ñoom bu ñu toogee seen akulaay taaraar ñoom est-ce que rusuñu gàcceluñu seen bopp gàcceluñu nation sénégalaise nekk ci ay kàcc ba pare ba adduna yëpp xam ko ngay ngay jël ay nervi mais li gën a grave yow ngay jël ay police jël ay nervi nii di di leen di leen romb ni di leen embarquer si seen ay biir oto ñu toog tey seen responsable toog di fen ay fenam ci ay vidéo même pas cinq minutes ñu démentir ko kon ça veut dire ñoom yàgg nañu fen tout ce que nous ont dit depuis deux depuis 12 ans sont des mensonges nañ ko waxta dee ok ci fen nañ peuple boo xam nag day fen ay nitam nit ñoo war a jug sàq seen ay yeb sàq ñun ba ñu waree sàq suñu yet dafa yàgg fii amul ay masla président bi day fen général bi di fen police bi di fen gendarmerie bi di fen ñoom ñëpp lañu ñu war a dissoudre dañ leen war a dissoudre ñoom. ok parce que sont des menteurs. d' accord bu leen bu leen yàgg ci ligne bi quoi gars yi ñu ngi bëgg a dugg wéy. waaw deuxième deuxième chose bi ma bëgg a notifier rek mooy que ne pasteur Macky Sall est en train de les étouffer il faut que les responsables de pasteur sortent à parler duñ bu ñu ragal génn wax. ah oui parce que dafa leen bëgg a étouffer dafa bëgg a asphyxier Pastef. c' est ça quoi mais quel qu'est-ce qui justifie leur silence man non, laa comprendre qu'est-ce qui justifie ñun dañu war a am temps réel ce qui se passe dans la maison de Sonko ils ont le droit ñoom war nañu xëy bu ñu xëyee war nañu xam lu Sonko yeewoo lu mu fanaane en tout cas en tout cas mobilisation bi daal euh, des jeunes engagés pour aller dégager euh, les les forces de l'ordre foofu loolu moo gën quoi je me demande à à quoi ça sert le service de communication de Pastef comprendre vous me comprenez D'accord. accord maa ngi jégalu quoi na ngeen xalaat ci loolu bu baax. merci beaucoup euh, oui allô. oui allô. Euh, oh affaire bi dafay surgel gars yi dañuy bousculer quoi <laughs> jag. bu leen yàgg ci ligne bi bu leen yàgg ci ligne bi quoi da day waaye voilà gis nga boo leen yàggee ci ligne bi rek day andi bousculade boo leen yàggee ci ligne bi day andi bousculade day andi bousculade quoi bu leen téye ligne bi bu yàgg. allo salaamaaleykum maaleykum salaam. bu leen yàgg ci ligne bi quoi bu leen andi surcharge yëpp waaw ma ne ma ne. instant yi ñëpp ñu ngi jël képp ku neex bi. Mm-hmm. na dem xool wér yaramam. commencé nañu di empoisonné nerf yi benn par benn. ah oui. ñi nga ñi nga gën ñi nga xamante ne dañ leen e, xam nañu ne ki c'est des têtes brûlées seen ndox yi ak seen lekk yi ñu leen di jox nañu préparer bu baax dinañu am méga seen biir te bu ñu wax waa Pastef bu ñu wax waa fenn ñoom ñi seet bopp ñoo ko di def ñoo jël xaalis yi dinañ ko dinañ ko gox par A ou waaw dinañu feebar feebarantu yu sew ay crise cardiaque ay problème yu sew sewaan yooyu ba ñu dee pour gi def na leen ko ba pare mooy ñi nga xamante ne dañoo gën a terrible foofu ñu leen di xaw a sonal tuuti voilà deuxièmement oui j'arrive non euh, deuxièmement maa ngi mm. leen di wax borom étage yi yu nekk si immeuble yi immeuble kese moo fees Dakar nervi yi di romb jël leen cocktail molotov yi ngeen tëmbal leen xeex day saf mondial Barthélemy Diaz nu muy laam-laamee noonu noonu yëpp dëgg naa ñu ne deux milliards lañ ko jox muy mu mu jël mu jël le reste yëpp di di di fay lu ndaw ba pare am na ñetti nationalité France lay dem toog wala États-Unis jàngul jonguwul ay nelawam doyuñu comme yéen sénégalais ay dof ngeen ñi nga xamante ne dañ leen di fay ngeen toog noonu bu leen yaakaar ne affaire Sonko moo nekk nii di xeex la ñuy xeex de sen bop la ñuy xeexal yeen wa APR sax yeen la ñuy xeexal na ngeen dugal lolu sen bir bop gis nga buñu ñu toogee bàyyi bi dinañu japp xalé goor góor yi yëpp jeune femme yi yëpp màgget rek la ñuy bàyyi ci biir kër yi bu boobaa di ngeen xamni lepp deug la duñu xol ki APR la yooyu parce que dañuy ne mën nga changer à tout moment fu ñu jël sen nerve yi commencé di len pofoné nga xamantene <laughs> ñi paré nañu lepp maa ngi leen di nuyu yéen yëpp di leen ziar. ok jaajëf Kolda demit. ah ah waaw dem loxo gaaw naa de loxo ba. bar pardon. oui. oui allo. lui, même donc, euh, <clears throat> li ñu am pour wax gars yi mooy euh, ñun xeex bi dañ koy continuer. on continue waaw grand ziar nañ. waaw ñu ngi nangu ziar. waaw ziar baax a baax. waaw sama ji ji sama xalaat rek ci waxtaan wi. maa ngi déglu sànq rek. am na mbokk mu génn am na lu mu wax ci baraag kii bi ci kër songo pour ñu dindi ko yoyu waaw man sama xalaat bu gatt du ma sañan buñ ko dindi comme que mom moy manam kilifa ci réew mi te daanaka moy président bi taw buñ tol ba ba nga man ko wax hmm. wax deug dañ ko wara sécurité comme ni sécurité président bi hmm. mooy yoon parce que ay ay gars ay ji rek ay comme gars yi rek ñu parce que ñi ay saay saay lañ tey duñ ko dindi won tay baye fi wa kër songo ñi rek te ñe man nañ fa jabal manam lu mat tay nangami nervi yu jeex te du boba mu nañu leen ki mo da affaire bobu dañ ko bàyyi sama xalaat la wax ci sa xalaat ko ñukoy sécurité noonu mo gën ci mom quoi pour man sama xalaat bu kat quoi ah, am na ñu bëri ñi ma wo sa ne di ma wax yooyu quoi aussi quoi mais dañu am mais gën sax grand moo gën sax ñi ñi am ah, il faut être c'est daal vigilance la ñu am vigilance am hmm. di di di di di di euh, di xel c'est à dire ñu war def bu ñu yeewoo il faut mu am ñi fa nekk ñii bu ñu demee ñii nekk fa ñi relève di am loolu la quoi loolu moo fi mën am contrôle comme ni ngay ni ngay ni ngay ni meew ci safara boo tegee meew. waaw loolu moom loolu moom dëgg la. ñu ngi koy xoolee nun ko war a xoolee. waaw nun nga ko war a xoolee. waaw fi mu toll nii ñoom man nañ fay ne. voilà xam nga te ñii mën nañ fay ne ñii doon wële parce que fi mu toll nii doo ko xoolee jamono gi daa jub te gars yi xam ne ko ñu raqale dara. bu ñuy ñëwee ñii mais ñoom nga takk moom ña nga fa sax suur moom baax na mais gars yi nañ fay nekk ñoom it di leen baax jeunes yi voilà patriote yi il faut que mu am ñu fay dem foog mu am ñu fay dem groupe bi bu demee gi groupe dem mais loolu mënul arrêté combat bi xeex bi waaw ah, loolu non affaire moom jeex na baraka waa ji moom ci fi ne waa ji jax na ne kay pourtant Ousmane <laughs> wéetu gars yi ñu ngi dem mu ngi yónnee ay nit dem di waxtaan na ko négocier ah. ma nga yónnee daf ci bëgg a jënd man am na benn information boo xam ne ñu ne ñu ne nday xadi ñaari procureur mhm. ñaari procureur ak masali ñu ne lañu bind pour wax ñaan nde ndey xadi pour mu dugal recours ñu mun a casser verdict bi mo a ah, kay mo <laughs> gars yi kay fi doon ne ne xadi ñi ngi ci kaw di ko teg pression bu ko bu ko bu ger jox xaalis pour Nous avons recours pour nous casser verdict parce que nous ñi xam nañ sa ah, non bi même justice française bi expert hmm. juge français nous condamnation valable pas valable. non valable valable parce que lañ ko chambre criminelle ñu ko ci dañ ah, menace de mort avec ah, ni blanchir ko ci mm. loolu ñëw ci na ko ñu euh, euh, détournement de de des jeunes des jeunes corruption des jeunes corruption des jeunes amul existé te loolu kenn war ko atté ci chambre donc affaire bi dafa nul baaxul donc Ousmane Sonko candidat lay nekk ah, candidat la ñi ngi xaar ñi ngi conseil constitutionnel mu ñu tout le monde. seen kër yi non kii moom day démissionné moom. seen kër yi day joxe nit du bokk. ba ngeen candidature Ousmane Sonko ngeen rejeté ko yéen conseil ko Badio Camara. yow lay waxal yow Badio Camara yow. que yaa nekk ci bopp bi conseil constitutionnel. gis nga nu ñu def kër ministre yi doo rëcc candidature Ousmane Sonko boo leen ko rejeté fii bu keroogee di ngeen que ne lépp dëgg la. o oh, grand kenn ñëwoo ko Sénégal. ma wax la ko teel. pour ñu <laughs> kenn grand ñëwoo ko voilà.

parce que dañuy may gis ci Amstron euh, TV Média en France ñu bëri woon nañu parce que dañuy bëgg xam li xew Sénégal parce que nous, nous bëggé japp buñu nous bëgg jappalé duñu comprendre Nous bëgg jappalé mais bu ñom comprendre ñu bëri comprendre ñu donc il faut que il faut que aussi communication nous ñu koy ci en français pour nos amis euh, panafricanistes les autres pays de l'Afrique et sur le plan national international amna ñu nga xam dëgguñu olof li ñu mën a way olof olof rek ay activiste malien euh, comment dirais-je euh, euh, ivoirien hein, ghanéen ñooñu ñëpp dañuy bëgg jappalé Afrique parce que ñom gëm nañu projet bi bu rëccee rek bu ñu ko tegee rek non Afrique fi lay jaar dem Afrique fi lay jaar dem donc dañuy soxla communication en français moo il faut que euh, ñi def communication mais en français à euh, un certain moment ma leen di ñaan su ma ci français boo leen mën intervenir en français ngeen intervenir en français pour ñu nous a gën a euh, véhiculer message bu mën parce que c'est vrai ñun langue olof Sénégal rek la am dañuy waxante dëgg gars yi ñun combat bu ñuy combat ñi bu combattre ni ñu olof Macky Sall est arrangé parce que Macky Sall dañ communiquer en français ñoom ñi ànd ak Macky Sall Il communique en français c'est international ñun ñu nekk ci langue bi rek olof bi rek donc suñu communication dañ koy étouffer ñun dañuy étouffer suñu communication bi mais sur le plan international duñu tek duñu duñu ñu quoi euh, on va pas marquer le point donc fofu il faut il faut que euh, il faut que ñi ñi ñi ñi dugal ko suñu communication à un certain moment parce que buñu ñuy kuy intervenir ci en wolof nga intervenir légui parce que suma duggé dama la ñaan suma duggé ci français rek kuy intervenir nga ñëw ci français quoi pour ça su yenn mbokk yi nga xam ne bëgg nañu xam ci luy xew Sénégal gis nañu image yi d'accord ñu ci li Macky Sall def bëgg nañu ak jàppale voilà ñoo ñëpp tamit ñu ñi mu ñu mun a bokk ci combat bi. waaw salaamaaleykum aleykum salaam oui. man lu tuuti rek laa amoon lu may wax mhm. a dee père billaay. waaw waaw waaw ñoo ci eh, mais jënd leen kër yi ngeen amee ko quoi protéger la life bi ah. waaw maa ngi nuyu ñëpp père rafetlu nañ seen liggéey trop sax. Mm-hmm. mais gis nga gan gi dafa nekk koo xam ne day day affiché indien di dawal kaboy yaa ngi dégg. 4 mm-hmm. avril bi lim ñu defoon bi 4 avril bi ñëwee deux jour ou trois jours après dafa bàyyi dëkk bi selaw bi affaire bi jàllee mu taalaat dëkk bi. waaw. am na luy am na luy xew si réseaux sociaux bi luy daw fan yi luy circuler nee nañ moom moo war a dugg intervention diggante moo Russie ak Ukraine yéen a ngi dégg. waaye mais moo voilà essence yi dëkk bi selaw na ndax xam nga bu waree dem foofu noonu il faut mu li mu li mu bàyyi war a selaw yaa ngi dégg. léegi nag ñu ngi leen di wax yéen ñi yéen a yéen a xam ne yéen a ñuy jàppale kontaan nañ bu baax mais yow Tunkara euh, kaay foofu yéen ñëpp ngeen ngeen gën a redoubler d'effort ñu ngi leen di gën a encouragé même Juan Branco bu si mënee jot sax mu jot si. Mm-hmm. affaire bi waa Russie jot si. Mm-hmm. waaw document deuxièmement de deuxièmement tamit affaire neuf yi ñu wax ñun suñu yoon nekku ci même bu fekkoon Mariam Fay Sall mo jur doom ñuy lijjante Serigne bu koy tudd sax ñun suñu yoon nekku ci yéen ngi dégg mhm. yepp pour divertissement la rek mhm. man lool rek la amoon lu may wax ngeen jàppale ñu ci bo wa réussi jot ci bu baax sax bu baax sax père d'accord bu démé yalla bu mu ñibbisi parce que Poutine Poutine yegul ni gars jënd nañ ay andu parce que mafia bi la mafia marché noir bi la waaye sa bu Voilà, euh, donc nous allons passer euh, euh, à la langue française parce que tout simplement, dans ce combat, nous avons besoin d'une ouverture sur le plan international et dans le cadre du dans le cadre, oui, surtout en Afrique. Et il va falloir qu'on bascule euh, donc euh, en français pour après revenir en Wolof et passer en Manding et en Jola. Oui. alors d'abord. Waouh. Nagamu. Sant. Ah, non, non, non, bah, non. partage live. Partagez le wow, parce, parce que, partage, barre ah. Ouais. waaw parce que parce que parce que aussi fi mom li fi wax mom yaaka fi pour nit ñi xam nga mën a mm. comprendre projet bi mën a comprendre aussi xeex bi nan lañ ko war a mën a defee pour mu pour mu am résultat bi ñu bëgg. Mm-hmm. loolu moo am solo. waaw mm-hmm. parce que xeex deux jours trois jours après nekk en pause parce que man awma lu ma gën a jaaxal pause bi ñu def depuis depuis depuis hier après midi. Non. loolu loolu lu ma jaaxal la lu ma jaaxal la. Mm-hmm. lenn kese laa gis aussi comme explication. mooy waa F24 mais qu'est-ce qui les prend en fait. lan la ñu bëgg expliquer sénégalais lu ñu xamul woon loolu mhm. lañ ne bëgg a expliquer parce que sénégalais yi ñoo jóg par eux-mêmes après le verdict génn jël seen responsabilité. Mhm. mais ñooñu looy defee waat ay manifestations yooyu organisées pour woo pour pour woowaat leen ci li nga xamante ne nekk nañ ci déjà. waaw ah, ñoom ñoo waroon rejoindre de wax dëgg yàlla. man je je je comprends pas je comprends pas en fait. parce que mhm. la dernière fois boo fàttali ko yaa ngi wax sax ay waxu waxu waxu je pense M24. Mais ça, c'était plus dans la symbolique par principe. Parce que nous, effectivement, c'était les gens qui avaient pris le devant en 2012 mhm. à Ablaïwad, dit le mouvement. Mais il faut que nous comprenions bien affaire. Le Sénégal de 2012 n'est pas celui de 2023. Non, c'est diamétralement opposé. Mhm. Voilà, la jeunesse de 2012 n'est pas celle de 2023. Il y a eu un homme politique qui a fait la différence entre temps. C'est quelqu'un qui leur a fait comprendre que mais attends mais ñi ngeen di fal ñuy lekk seen xaalis di sàcc seen ay milliards di détourner seen kii di leen di leen jaay doole ci kaw li ngeen leen dénk mais attends est-ce que xam ngeen ne seen xaalis lañ koy defee et ça ça a changé tout à fait en fait la méthode de pensée mm-hmm. ñun dañu amoon ay bour mais léegi on on sait que ñii fi nekk mais suñu àll la ñu yor le peuple qu'il fallait motiver avant li ko li ko li ko anglais di waxee l'idée mais c'est plus la même. Elle est mhm. sortie défendre un homme, un leader qu'il a choisi. Donc, moi, je me disais, Parce que F24 aussi, F24, ce qu'il faut comprendre, moi, une organisation politique. Non, non, non, non, non, non. C'est. Organisation politique. Voilà. C'est euh, euh, euh c'est un cadre, quoi. Euh, donc, une plateforme voilà. qui est là. Le cadre, bon. Mmh. Mhm, mmh. cadre, bon, faut je veux préciser, mooy ni ku ànd ak Ousmane Sonko mi ngi ci mais kuy xeex Ousmane Sonko mi ngi ci. waaw. c'est ça le problème en fait léegi bu fekkente ne ñiy xeex Ousmane Sonko ñu bëgg a casser le mouvement actuel mais est-ce que ñun dañ leen war a seetaan. non non non moo tax man man je suis dans la résistance man moom. man je rentre pas dedans quoi dans le truc de de pacification, marche. Ils n'ont qu'à aller faire leur marche là-bas. Et ceux qui optent pour la résistance, nous, on continue pour la lutte. Seule la lutte libère. Tout à fait. Seule la lutte libère. Parce que aussi, parce que aussi son co-candidat doit y Non, il faut se battre. Hein. Parce que ça, ne sera pas servi sur un plateau d'argent. Non, non, non. Moi, lui-même, Aïda pour eh, eh, que journaliste lui pose question, euh,

combattant la lutte seule la lutte libère mm-hmm. Mm-hmm. parce que mm-hmm. Kim fi n'est pas un démocrate c'est pas un démocrate De foutre. dafa parce que Sonko Sonko aussi il faut que nous comprenions ko grand débat ñëwaat discours il faut que nous comprenions que parce que am peut-être en off là, la koy après mm. en privé mm. il faut que nous comprenions que nous Sonko di di cax yenn Sonko daf ñu focus Et ci est, bu combat commencé waratul am pause mais ñun qui est-ce qu'on écoute actuellement ba ba lu divertir ñu parce que c'est diversion la ñu actuellement on est en train de nous divertir. ok euh, euh, euh, Mas après cette intervention je vais revenir en français quoi. t'en fais pas oui. on est en train de nous de nous de nous divertir. voilà voilà te loolu ñun ñoko ñun ñoko wara bañ. tu vois te parce que demb dégg naa aussi d'ailleurs ku ku ñëw naa la non. nañu suivre F24. ah non parce que ndank ndank kooku moom dootul dellu si il va il se là il va plus revenir da ngay naxante ba japp parce que parce que mujj ma mujj ma dugg parce que live bi moo xawoon guddee. xam nga mais mm-hmm. li ko wax non mo ci nek Macky nekul encore une fois ko xam dañuy waxtan ak mom voilà c'est quelqu'un qui va réagir par la force. c'est tout. voilà donc limay bëgg terminer rek pour bàyyi sa gaay yi dugg mooy internet apparemment rétablir nañ ok xam nga. Mhm. voilà donc loolu laa bëgg mais après on en off dinañ waxtaan incha allah. d' alors. Euh, merci pour euh, la langue wolof euh, s'il vous plaît euh, donc euh, euh Balde allô Balde oui merci pour nous allons passer à la langue wolof communiquée en français parce que vous savez que nous avons des aussi des des, des, patriotes qui sont, qui sont sur le plan. Oh. Oui, allô? mais grand ziar Arna la. waaw ñu ngi nangu ziar. oui. mais grand ziar Arna la ziar naa la. waaw maa ngi ziar waaye temps yi dama lay jéem a jot ba sonn mais réseau bi baaxul. waaw. waaw mais man dama bëggoon intervenir quoi sur quelques points rek. waaw yaa ngi ci kaw. parce que man booy aussi man seen vraiment seen pause bu ñu def depuis ci dëmb man ça m'a vraiment étonné quoi. Mhm. est-ce que amul fenn fu yëngu. parce que combat moom boo si nekkee. boo demee ba dominer sa sa sa adversaire warutoo dellu ginnaaw. waaw waaw waaw waaw mais waaw. booy aussi comme li ma la doon wax booy gis nga xeer yi baax na trop mais gis nga bu ñu wutoon lance-pierre ñu wut ay plomb plomb parce que la kooku dóor day perte waaw par force kooku dóor day def impact parce que nerf ñu ngi leen di armé ñëpp gis nañu aha lu waa ji waaw mais xam nga xam nga loolu booy

waroo xaar ba ñu ne la guerre bi suba suba am na guerre nga ne non non non nga bugg a wàcc bopp problème. ah. cocktail molotov bi da nga koy defar lu bëri da ngay defar lu bëri. su soog ngay defar teg toog di xaar bu yàqu. ok. ñun prévoir conséquence toog di xaar. gars yi da nga leen di bet. d' accord d' accord ma jël kii urgence ma jël kii urgence la xaaral xaaral may ma. Allô, ah, Mais may may ma rek jàmbaar may quoi Waouh, Waouh, waaw boa boa não não seja de sasa, Bwana mangi datu yudubi, mangi não yudubi. Bwana. No, ipase no, não no, ipase no, amna. Wow, da, d'accord. Oui, Baldé, tu termines Danel quoi, Modougo. Euh, wow. Allô? Waaw. Ça aussi man waa F24 une conférence de presse yi dafa doy nous sur le terrain pour jéem a de boy, ça ok. non quand sur le terrain de boy. parce que bu ñu ci gisee benn membre wala ñaar ba ñett booy dañuy gën a am motivation. mais ñoom dañuy toog conférence de presse sur conférence de presse chaque deux jours trois jours ñu bëgg a def conférence de presse ku ñuy wax du dëgg wax Ousmane Sonko wax na leen ba taay ci rapport de force la xam ci ay maslaxa yooyu noonu ndoxu bi ci amatul lu ñuy masla ñun yëpp xoolal ñu la dóor ay ay kii bracelet électronique ñu la dóor bracelet électronique waay Voilà a qui, ne qui kii négociation rapport de force la xam rapport de force Qui n'a pas de vergogne ok ok il n'a pas de vergogne Qui regarde les a xeex ak moom jëlee ko fi ndax On am on est fatigué d'accord Voilà, donc nous allons rentrer parce qu'il y a, euh, vous savez, on est écouté aussi euh, sur le plan international. Il y a ceux qui n'entendent pas euh, la langue Wolof, alors donc nous allons passer un peu en, français. Voilà, donc pour ceux qui nous écoutent en français, bon, donc ce qui se passe au Sénégal, ce n'est rien d'autre que euh, nous avons à la tête de ce pays euh, donc un régime dirigé par un dictateur qui s'appelle Macky Sall, qui est à la tête de ce pays, qui a fait 12 ans donc à la tête du pays avec son régime dictatorial euh, donc, euh, son règne est taché de sang parce que tout simplement, euh, on peut décompter donc 40, 54, oui, moi que j'ai calculé, 54 assassinats des jeunes, des jeunes manifestants, des patriotes qui veulent défendre leurs intérêts, qui se battent pour libérer leur pays, euh, donc, qui veulent aspirer à la souveraineté, puis dire non euh, à, à l'envahisseur qui est la France, qui est en train de dicter euh, sa loi, tout simplement pour une jeunesse donc consciente, une jeunesse qui aspire à aller de l'avant, euh, a toujours devant lui un leader, le leader charismatique de l'opposition qui s'appelle le président Ousmane Sonko, qui a prouvé euh, donc le plan national et international. C'est un vrai panafricaniste, alors qui, est porteur d'un projet avec son parti PASTEF, donc euh, un parti panafricain, qui, avec à l'espace de huit ans de règne, est devenu donc le parti numéro un et le leader charismatique de l'opposition. Bon, mais il s'est trouvé que nous avons un dictateur, Macky Sall, qui lui choisit ses candidats. Alors, si jamais il sait que euh, <laughs> ce, candidat va lui poser des problèmes, alors il faut utiliser, instrumentaliser la justice pour l'écarter. C'est ce qu'il en a fait avec euh, Karim l'accusé de détournement des deniers publics. Euh, après la chute euh, du régime de Pérez, euh, son père qui était à l'époque euh, président de la République, après sa chute, donc euh, battu par lui Macky Sall, qui avait combattu, donc qui était contre le troisième mandat. Et aujourd'hui, Macky Sall a tué les Sénégalais pour rester au pouvoir pour un troisième mandat. C'est ça le problème au Sénégal. Donc le combat que nous sommes en train de mener, après avoir éliminé malhonnêtement donc Karim Watt, il a su éliminer Khalifa Sall. Alors donc, troisième opposant à vouloir éliminer, c'est le président Ousmane Sonko. Et en l'accusant euh, de viol, complot, drainer le pays pendant deux ans, quelques mois, dans, un, euh, dans une mensonge, donc euh, un complot mensongère, et arriver à la, fin, donc à l'approche des investitures, alors la justice a tranché et a blanchi Ousmane Sonko euh, qui, a été, qui, était, euh, qui, était accusé de viol et tentative d'assassinat avec main armée. Donc tout ça, toutes ces accusations sont balayées à la touche. Mais pour l'empêcher de devenir candidat toujours, ils lui ont condamné deux ans ferme avec pour corruption de la jeunesse. Mais c'est de la merde. Ouais. Je ne vois pas quel jeune, euh, aujourd'hui, dans cette 21e euh, siècle, euh, le réveil de l'Afrique, un jeune, un jeune corrompu, corrompu pour quelqu'un qui se lève, qui se bat pour ses droits. On dit que voilà, il a été corrompu par un leader. C'est de l'insulte. Voilà le Sénégal, la justice donc de la famille Faisal. Donc pas une justice républicaine, parce que Macky Sall en venant il a trouvé une justice républicaine qu'il a su transformer en une justice de la dynastie Faisal. Parce que lui, il s'est prenant euh, nom de famille, c'est Sal. Sa femme, euh, euh, nom de famille, c'est Faï. Donc, c'est tout de suite la dynastie Faisal. Voilà, donc c'est une justice de la dynastie Faisal. Alors, En 12 ans, Macky Sall a détruit la justice sénégalaise. En 12 ans, Macky Sall a détruit la police républicaine, transformée en une police famille dynastie Faisal. La gendarmerie républicaine a une gendarmerie euh, de la dynastie Faisal. Donc, ils tous instrumentalisés uniquement pour éliminer le candidat de l'opposition, en l'occurrence le président Ousmane Sonko, président du parti de PASTEF. Voilà aujourd'hui où en ont. Des juges, le juge Elagi, Issa Ndiaye, qui a rendu le verdict, a brûlé le pays. Après la verdict, après euh, leur verdict là, alors donc le, chaos tout de suite a, sonné. Alors, euh, chers Africains, panafricanistes, c'est cette injustice que les jeunes, conscients de leur avenir, les jeunes qui veulent aller de l'avant, les jeunes qui aspirent à ce que leur pays puisse devenir un pays souverain, que le Sénégal puisse prendre son destin en main, ce sont ces jeunes-là qui se sont levés pour dire non à l'injustice. Trop, c'est trop, il faut arrêter et dégager Macky Sall du régime. Ils ne veulent pas, nous n'accepterons pas que Macky Sall soit candidat. Parce que tout simplement, la Constitution l'interdit. Alors, pour pouvoir maintenant euh, euh, faire peur aux Sénégalais, Macky Sall a détourné les 45 milliards qu'il est allé payer des armes en Russie et en Israël pour venir tuer les Sénégalais avec ses milices, ses nerviers, qui aujourd'hui, fusil en main, accompagné encadré par la police Faisal, tirent sur des jeunes Sénégalais comme des lapins. Alors, le bilan d'assassinat s'élève à 54 tués pour tout simplement écarter un candidat à la course à la présidentielle, mais imposer un troisième mandat illégal. Voici Aujourd'hui, ce qui a provoqué euh, euh, euh, le feu au Sénégal, toute cette semaine-là, et la résistance continue, et nous allons continuer à nous battre. Parce que tout simplement, nous n'accepterons pas que des arrivistes comme Macky nous n'accepterons pas que des accidentés de l'histoire politique puissent venir imposer donc leur façon de faire en s'alignant avec la France qui, est derrière dans toute cette mascarade-là pour pouvoir nous imposer un valet de la France, un préfet de la France comme Macky Sall, afin de pouvoir permettre à la France de mettre ses mains dans nos ressources. Le Sénégal est hyper riche, mais le Sénégal est trop pauvre. La précarité de la pauvreté a vraiment dominé les jeunes. Ces jeunes sont dynamiques, intelligents. Voilà, ces Africains, ce qui se passe au Sénégal. Alors, nous avons pensé euh, nous battre pour libérer notre pays. Parce que tout simplement, euh, avec un projet porté par le président Ousmane Sonko, un projet qui fait peur à l'Occident, qui fait peur à l'envahisseur, qui fait peur à la France, mais un projet qui s'attaque au système. Et c'est ça que nous, nous voulons, nous voulons, euh, c'est ce que nous voulons combattre. Voilà, c'est ce que nous voulons combattre. Et vous avez vu ce qui s'est passé. J'utilise les pick-up des véhicules de l'UNICEF, offerts par l'UNICEF, pour transporter leurs nervures, pour transporter les, transporter les milices, encadrées, appuyées par la police sénégalaise qui est devenue une police faciale pour tuer les Sénégalais, afin de satisfaire le dictateur Macky Alors, ça ne passera pas. Le combat, nous allons continuer à nous battre. Parce que pourquoi parce que Macky Sall n'a pas le droit de briguer un troisième mandat. deuxièmement, tous nos ressources sont lapidées. Les ressources sont vandalisées. Le foncier est vandalisé. Le pays est mis à genoux. Ils sont devenus tous des milliardaires. Ils se sont enrichis sur le dos des Sénégalais. Et pourtant, en 2000, Macky était dans l'impossibilité, dans l'incapacité de payer un, appartement de 50 000. Il peinait à le payer. Aujourd'hui, il est devenu le plus riche du régime. Sa femme, qui était pauvre, est devenue, sassise sur euh, une richesse de 800 milliards. Ils ont pillé l'économie de ce pays. Mais son beau-frère est devenu aussi milliardaire. Bref, tous ceux qui s'accompagnent avec Macky Sall sont devenus milliardaires. Ce régime-là, tant que tu es avec le régime, même si tu fais des, euh, des forfaitures, euh, donc tu n'es pas inquiété. Mais si tu n'es pas de l'autre côté, si tu, es, tu de l'autre côté et que tu n'es pas d'accord avec la politique de Macky Sall, tout de suite tu es arrêté. Il y a 700 personnes de détenus politiques en prison. Chaque jour que Dieu fait, Macky Sall et son régime persécutent le peuple sénégalais. Ils arrêtent les Sénégalais arbitrairement. Ils les auditionnent arbitrairement. Ils les mettent en garde à vue arbitrairement. Ils sont déférés arbitrairement. Ils sont condamnés, jugés arbitrairement, condamnés arbitrairement, emprisonnés arbitrairement et torturés dans les, les prisons. Actuellement, l'information qui vient de tomber, même dans les prisons, ils continuent à assassiner les jeunes. Ça, il faut que le comprenne. C'est pour cela, euh, je ne sais pas euh, qu'est-ce que les droits de l'homme attendent. Il y a On tue au Sénégal. Ce régime assassine. Voilà un peu dans le contexte où nous sommes. Maintenant, ce dossier de complot monté par la femme, la première dame, Madame Faisal et Macky Antoine Diom est dedans. Jordan est dedans. L'avocat Gabi est dedans. Et Mbaye est dedans. Alors pour aller utiliser euh, une gasse nommée Adissa pour accuser tout simplement de viol et menace d'armes ok, au leader de l'opposition qui draine du foule, du monde, en l'occurrence le président Ousmane Sonko. Tout simplement pour l'écarter des élections. Parce que Macky en a fait avec Karim ça a passé. Il en a fait avec Khalifa Sall, ça a passé. Mais cette fois-ci, ça ne passera pas. Parce que la vérité a triomphé. Ousmane Sonko n'a été jamais condamné pour viol. Il n'a jamais été condamné par la justice Faisal euh, pour euh, menace euh, de mort avec arme. Donc, il a été tout simplement condamné pour corruption de jeunesse. Et dans, dans le contexte et la, la, chambre euh, de criminels où ils ont accusé cette accusation, c'est pas normal. C'est pas dans cette chambre-là qu'ils devaient, euh, le juger. Pourquoi corruption Et il n'y a pas de corruption. Parce que s'il s'agit de elle dépasse, elle dépasse presque les 22 ans. Euh, il y a d'autres qui me disent qu'elle a 28 ans. Donc, elle n'est pas, elle pas jeune. Si c'est corruption de la jeunesse, c'est quelle jeunesse Ce n'est pas cette jeunesse sénégalaise-là qui veut réussir, qui veut se développer, prennent des pirogues de fortune pour braver l'océan Atlantique. Certaines meurent dans l'eau. Certaines ont réussi à traverser l'océan, mais dans le désert, en Libye, ils sont retenus prisonniers, torturés, vendus comme des esclaves, ces jeunes Sénégalais, à la recherche d'un avenir meilleur. Certaines ont réussi à traverser les océans libyens pour atterrir en Italie. Ils sont euh, retenus dans des camps de concentration. Alors, voilà l'avenir de cette jeunesse-là. Donc, euh, au vu de tout ça, donc, il y a une révolution qui est là. Nous allons continuer à mener le combat. Et dans ce combat, nous avons besoin d'appui des pays euh, frères d'Afrique, les panafricanistes. Alors, voilà la situation au Sénégal, parce que souvent, on nous impose, on nous indexe, on nous accuse de parler dans nos dialectes c'est-à-dire Wolof, euh, Mandé, Diola ou bien quelque chose comme ça, et que l'international veut en découvrir, veut savoir ce qui se passe. Aujourd'hui, nous avons un régime criminel qui tue, qui assassine, qui détourne l'argent du contribuable sénégalais, qui manipule la justice, qui manipule la police, qui manipule la gendarmerie et qui a des milices avec lui. Détourner 45 milliards, l'argent du contribuable sénégalais, pour aller acheter des armes. Nous avons le document ici, nous allons tout de suite vous présenter euh, euh, le, dossier là. Euh, donc, le dossier de. vous allez comprendre le dossier, c'est une version française, mais nous allons vous le, quand même vous présenter le document, le vidéo, pour que vous puissiez comprendre que ce qui se passe au Sénégal, c'est grave. Écoutons donc ce qui se passe au Sénégal, les gars. à l'endroit de la communauté internationale. Nous avons entendu le ministre de l'Intérieur sénégalais, Antoine Diom, dire qu'il y a des forces occultes. nous avons également entendu certaines autorités de la police nationale sénégalaise dire qu'il y avait des étrangers qui possédaient des armes, que même la police ne possède pas. Nous avons considéré que ce qu'ils ont dit, au regard des images que nous avons tous vues à travers les réseaux sociaux, que ce qu'il a dit ou bien ce que ces autorités nous disent, c'est faux et que c'est des mensonges. Mais nous n'allons pas nous limiter seulement à vous dire que ce qu'ils ont dit, c'est faux, car ceux qui ont des armes automatiques et que nous avons vu, ce sont non seulement des Sénégalais, mais ce sont les nervis à eux. Et nous allons même vous dire la provenance de ces armes. Ce que vous êtes en train de voir dans votre écran est une facture d'achat d'armes de l'État du Sénégal. Nous allons y revenir cette facture d'achat date du 30 septembre 2022 à Saint-Pétersbourg, en Russie. Vous avez vu ce qui est écrit dans ce document-là, que ce, facture, ce document doit être envoyé au MV de l'ITSA, qui se trouve au port autonome de Dakar. Nous allons vous montrer ce qu'ils ont acheté comme étant des munitions. Même si le document est en anglais, facilement vous allez voir. Ce que vous êtes en de voir comme ça, consigné, vous voyez présidentielle of the Republic of Senegal, Avenue Repos à Senghor, 04026, Dakar, Sénégal. Notify adresse, l'adresse de livraison et le palais présidentiel de la République du Sénégal, Avenue Repos à Senghor, 04026, Dakar, Sénégal. Maintenant, la grande question est qu'est-ce qui a été acheté à Saint-Pétersbourg et qui a été acheminé au port autonome de Dakar et livré au palais présidentiel. De quoi il s'agit D'après le document toujours que vous êtes en train de voir, le 30 septembre 2022, l'État du Sénégal, en tout cas le palais présidentiel, a fait convoyer à travers l'IPSA des conteneurs de 27 palettes, de 22 palettes, pour constituer en tout 100 palettes de munitions de chasse et de munitions de pistolet. La grande question, les armes que nous avons vues chez les meubles de ce régime-là, c'était des armes automatiques, des armes de chasse et des armes de pistolet, destinées au palais présidentiel le 30 septembre 2022. Est-ce que le palais présidentiel a vocation à acheter des armes Ça, tout le monde sait que le palais présidentiel n'a pas cette vocation-là. Et pourtant, nous avons vu, comme vous le voyez vous tous, ces documents-là qui démontrent encore une fois de plus que le palais présidentiel a acheté des armes, euh, des munitions à Saint-Pétersbourg le 30 septembre 2022. Ça, nous l'avons vu. Mais il y a pire nous allons vous montrer. Ce que vous voyez là, c'est que c'est des munitions achetées également qui proviennent de l'Israël et la destination, c'est le palais présidentiel. Vous venez de voir l'autorisation d'enlèvement provisoire avec les cachets de la division des douanes de la Dakar, cachets des douanes, cachets de transit cachets également de la République du Sénégal avec la Direction générale des douanes. Tout cela, encore une fois de plus, montre que des achats de munitions ont été faits par le palais présidentiel. C'est ça qui interpelle. Comment peut-on acheter des munitions qui viennent du Sénégal et qu'on nous dise que le destinataire, c'est le palais présidentiel Ça, c'est ces achats-là que je viens de vous démontrer, parce que le 30 septembre 2022, le conteneur normalement a quitté Saint-Pétersbourg il est arrivé à Dakar vers le 20 octobre 2022, c'est-à-dire 20 jours après, le conteneur est arrivé avec ses palettes remplies de munitions. DP a joué également son rôle parce que c'est DP qui a servi euh, à travers l'ITSA. Vous avez vu les transferts. Ce transfert-là a été fait à telle date C'était le 24 octobre 2022, c'est-à-dire quatre jours après l'arrivée du conteneur. Vous avez vu également ici, on nous dit que ce sont des cartouches. Vous voyez, cartouches de 21,416 tonnes, cartouches de 21,416 tonnes. Donc, ils ont au moins amené 5 conteneurs dont les quatre mesurent 21,416 tonnes et l'un 18,281 tonnes. Ça, nous l'avons vu, ça s'est fait à travers Polytrans qui a assuré le transport et du Watch, naturellement, a assuré le déchargement avec le transit et l'assistance. Vous avez à travers ce document, toujours, la liste des camions qui ont transporté les conteneurs du port autonome de Dakar vers leur destination à travers les panneaux de polytrans. Vous avez vu les numéros de camions. Si vous voulez vérifier aa 155 GR, AA819JY, al 92 c KL 0727D AA175 FS. Si vous vérifiez tout cela, vous allez vous rendre compte que ce sont des camions qui appartiennent à la flotte de Pénitence. Et vous avez vu également les numéros de téléphone des chauffeurs, en tout cas des personnes qui, vont, qui sont chargées de les convoyer. Ce sont ces camions-là qui ont convoyé des conteneurs chargés de palettes de munitions. Ça également, il fallait qu'on vous le montre. Les transferts à la Société Générale, c'était le 20 octobre également, les transferts d'argent. Ces transferts-là ne sont pas les transferts d'achat des, des, ce sont les transferts des services rendus à partir du port autonome de Dakar jusqu'au jusqu'au convoyage. voyage. Là également, fin du virement fait par BBC Consulting Service. Vous avez vu tout cela à travers du World. Donc, qu'est-ce qu'on voulait vous dire Que les armes que vous êtes en train de voir au Sénégal, de la communauté internationale, ce que l'on vous a dit, ce que la police vous a dit, ce que Antoine vous a dit, ce sont des mensonges. S'il y a des munitions, s'il y a des armes qui sont entrées au Sénégal, c'est entré au Sénégal à partir du 20 octobre 2022, convoyé depuis Saint-Pétersbourg destination les présidentiel de la République du Sénégal, alors que le palais présidentiel n'a pas vocation à acheter des armes. Comment peut-on expliquer ces achats-là Raison pour laquelle nous considérons, par direction que ce qui se trouve aujourd'hui au Sénégal, un pays dans l'ombre, avec des armes qui peuvent tuer des centaines, voire des milliers de Sénégalais, ces armes-là ont été entrées au Sénégal par le palais présidentiel. Et voici les preuves que nous venons de vous montrer. For the record, we're out here. For the love of music, we are rising. Let's get to work. mbokk yi nga xamante ne yéen ay seetaan écran yi yi yëpp bëggoon a wax rek gis nañu ki nga xamante ne moom mooy euh, le ministre de l' intérieur Antoine di wax wax force occulte gis ñenn ñoo xamante ne ay autorité lañu nekk police nekkat euh, waaw gis nañu ñoo xamante ne de manifestant yi dañu yor ay armes yu grave waaye loolu ba ko waxee firndal na na li wax ay kàcc la dara du ci dëgg ndaxte image yi wone rek mooy ñi yor armes yi saa su ne ñi ànd ak ñoom nekk seen wet waa police la loolu mooy li si njëkk bi nga xamante ne seetlu nañ ko ñaareel bi ñun dañoo amoon ay information yu wóor yoo xamante ne si euh, depuis deux mille vingt deux état wu Sénégal palais présidentiel pour ne pas dire état palais présidentiel moom moo dem doon fële ca Saint-Pétersbourg le 30 septembre deux mille vingt deux ay armes bi ñu ko tëddee ñu ngi nekk si Ndakaaru waaye lan la ñu jënd dañ ma leen yàppale ay bal la boo ko gisandoo gis ngeen fa ñu ko jëndee ko jëndee fa la nga xamante ne moom mooy chef bu fan la jëm présidence de la république du Sénégal fan lañ koy wàccee maanaam destination bi palais présidentiel de la république du Sénégal fan moo koy indi net lit sax mooy pourvoyeur bi fu muy jógee ma ngay jógee Saint Pétersbourg fu muy wàcc Dakar fii ci Sénégal waaye loolu lan la ñu ne la ay munitions la yoo xamante ni munition de chasse ak munition yoo xamante ne ay pistolet la yoo xamante ni gis nañu ko ci yooyu yëpp mi ngi def lu toll ci cent vingt yoo xamante ne yow na fii ci Sénégal di palais présidentiel ñun ñoo ko gisandoo nii xam naa nii ko sos lii ay këyit la yoo ko seen yoon boo jegee ci wàllu yi muy lu leer leen lii ñoo ko gisandoo ay munition jënd nañ ko lu toll ci ay palettes yoo xamante ne a nañ ko cent vingt palettes

muy loo xamante ne kenn mënatu koo laam-laame ñu nañu kat yéen lii ci dëkk bi xale yi la bal yi ak ñi nga xamante ne ñooy loolu police wax du dëkk la koy dëgg te ñoom waxoon na ko mooy ñoom ñoo armé seen i néeg ñu dugg ci dëkk bi ñu gaañ xale yi te li ñu gis ñoom ñu jëm ko ci ay arme génnagul parce que lii fa mu jëmee réew mi bu ñu yàlla dimbaliwul dëkk ci guerre civile ba yéen ñëpp gën li nga xam ni moom la fi Macky Sall daal li nga xamante ne ne woon dina leen Voilà, donc je crois que euh, la cause est entendue. Je crois que la cause est entendue. Alors, c'est ça, c'est ça le problème. Euh, alors, c'est des. Je vous signale que il y avait une organisation des journalistes indépendants basés en France qui ont effectué une enquête sur un montant global qui tournait aux environs de 45 milliards qui faisait l'objet d'achats d'armes. Le document était sorti et que euh, ça a fait un bruit, mais pas tellement, parce que vous savez, au Sénégal, il y a des journalistes corrompus. C'était comme euh, la même chose lorsque Franck Timis et le petit frère du président de la République, à l'occurrence Aliou avait vendu notre pétrole à ce délinquant de Franck Timis. Alors, les journalistes ont fermé les yeux, ils ne voulaient pas en parler, mais il a fallu que CNN en parle pour que ça devienne une bombe au Sénégal. C'est la même chose. Alors, donc, ils ont baissé les yeux sur ce trafic d'armes, donc banditisme, d'un à banditisme. Donc, il a fallu que euh, euh, ces journalistes indépendants sortent pour que maintenant euh, ça se euh, pour qu'ils puissent en parler parce qu'ils n'ont pas de solution. Euh, voilà, voilà.

Sénégal tay ñin ñangi joy ñi ñi di daanu. mais père oh, père. ma ngi ci français bien ah, pour pour gars yi ñuy déglu si euh, panafricaniste yi quoi gars yi ñi critiquer né olof rek lañuy lak ma ngi ci version français bi est-ce que mu nga ñëw ci français bi comme ça ñom ñi xam li xew après nga ñëwaat ci olof bi. voilà. ok voilà tu peux parler en français. voilà donc écoute d'abord moi je je suis rentré uniquement pour te dire, pour saluer et saluer tous les gens qui te suivent mhm. euh, sur, ta, chaîne euh, TV. Moi, mhm. je voulais seulement euh, dire aux, gens que est-ce que les Sénégalais sont conscients Est-ce que les Sénégalais sont conscients de ce qui se passe dans ce pays Parce que tu viens de passer un documentaire. Un documentaire où c'est la présidence lui-même qui achète des armes et des munitions qu'il a transporté à partir de la Russie et d'Israël. Et, est-ce que, les, Sénégalais sont conscients Parce que les munitions qu'ils ont achetées, ce pas des munitions tracées par, les, par le ministère de la Défense. Donc, ce ne sont pas des, munitions qui sont reconnues par l'armée. On ne peut pas trouver, quand on tue quelqu'un, on ne peut pas trouver quelle arme a tué. Ouais. Voyez, voyez, cette mafia de, criminels que, que est en train de faire dans ce pays. Allez, Badra. Mhm. Bon, je, j'attire l'attention de tout le monde, de tous les gens qui nous écoutent. Ce qui se passe au Sénégal est très grave. Si un chef d'état-major, l'armée nationale, qui a pour mission de sécuriser le, le, le territoire national, les frontières, l'intérieur, la sécurité de la population, on fait rentrer des armes en direction du, palais et que le chef de la n'est pas au courant, il faut casser cette armée, vous n'êtes plus dans une armée, le Sénégal n'est plus sûr, il n'y a pas de sécurité au Sénégal. Il n'y a plus de sécurité au Sénégal. Un chef d'état-major, on fait rentrer des armes sur le territoire national. Toi, mission est de surveiller le territoire national, garantir la stabilité, garantir la sécurité des populations. On fait rentrer des armes directement au palais. Le chef d'état-major, qui n'est pas au courant, on distribue ça à des nervis, ils tirent les gens et les munitions ne seront plus identifiables. On ne peut plus identifier quelle arme qui a tué. Parce que, avec l'armée, les munitions sont numérotées. Est-ce que vous comprenez d'abord Oui, répéteriez. Les munitions et les armes sont répéteries. Et chaque arme, euh, ils savent qui possède chaque arme. Non, mais ah, Je, dis que chaque douille, chaque douille qui tombe en bas, il y a un numéro, on peut savoir ça vient d'où. Mais maintenant, il n'y en a plus au Sénégal. Maintenant, il a acheté des armes avec des trafiquants. Donc, le marché noir. Rentrer sa sur le territoire national. Mais ça, c'est ça, c'est dangereux, ça. Pour tuer les Sénégalais, les jeunes. C'est mhm. dangereux. Et je vous promets il y a une dame qui, qui, est, qui est rentrée tout de suite là, elle a parlé d'une chose très importante, parce que je l'ai dit hier dans un live aussi. Je l'ai dit hier dans, un live. Donc, elle, elle, a confirmé ça, parce que j'avais lancé un message au nervi. Mhm. Parce que il, il a deux. Il a l'énergie et il a les mercenaires. Donc l'énergie, je lancé un message hier pour leur dire que sachez que vous allez vous retrouver dans, dans, dans, dans, les mêmes problèmes que les tirailleurs sénégalais. On vous envoie en mission, vous finissez la mission, après on va vous exécuter. C'est comme ça que Macky va les faire. Ah, mais c'est ça, ça a commencé. Hein? Parce que déjà, nous ils ont commencé à poser les, le système. Il y qui est rentré, qui, a dit ça déjà. Moi, je l'ai dit hier dans un, live, de, je ne sais pas de qui, de Tempo ou quelque chose. Je vous ai dit que les sachez que le monsieur, il va vous tuer. L'argent qu'il vous donne, vous, savez, vous, avez, vous avez vendu votre âme à Macky à Farbongom et à, euh, à, à et à Amadouba. Vous les avez vendus votre âme. D'abord, je, vais, te dire, je, veux que les Sénégalais sachent. Est-ce que tu sais que Macky Sall, les vivants, là, qu'il donne les armes là, tu crois que Macky Sall, il va les laisser après vivants pour que demain, ils vont juger. Là, ils ont tué les gens. Là, ils ont enterré les gens. Est-ce que Macky Sall va les laisser vivants Donc, c'est charnière, quoi. Mais c'est tout, leur le Mais Macky quand il va terminer avec eux dans leur mission, il va les exécuter, tous ces nerfs-là. Ah, ils ont commencé à les exécuter. Il va les empoisonner, ou bien euh, il va commencer à, tuer, à les tuer, à dire que c'est l'opposition qui les tue. C'est comme ça qu'il va faire, il va les éliminer. Parce que c'est des gens qu'on a armés pour, commettre des crimes. Et que demain, si l'État change, Macky n'est plus là. Même s'il a pris la fuite, on le poursuit sur le plan international. Mais ces gens-là vont, témoigner de l'argent qu'on les a donné, des armes, des gens qu'ils ont tués. Actuellement, au Sénégal, vous vous dites qu'il y a 16 morts depuis les trois jours-là. Mais il n'y a, pas, a de 16 morts, mais d'abord. D'abord, il n'y a pas de 16 mhm. morts. Il y a combien de disparus Combien de personnes sont disparues et moi, j'ai eu l'information qu'on tue dans les prisons là. Je te dis, il tue et il lance dans la mer. Putain. Le, monsieur, le, monsieur qui, le monsieur euh, Babacana. Baba ben, Bah, aimez, le, aimez, life là, oui. Mm Lui, il a été tué et lancé et la mer l'a rejeté. Oui, le rappeur Babacana, oui. Et ça se voit, les vidéos drainées drainé par terre par, par les forces de l'ordre. D'abord, ah, laisse-moi terminer. Je vais te dire l'histoire de ces jeunes mhm. Et qu'est-ce que Macky a fait Et par Bongo, ils sont partis corrompre son grand frère. Ah oui Son grand frère qui est sorti parler là. Oui. Ils l'ont corrompu. Il n'a pas dit la vérité. Parce qu'il dit, on a dit que le, jeune a été rejeté par la mer et, il était sur la, sur la plage. Il a dit non, nous, on l'a trouvé à la mort. le problème, c'est que quand il, ment, Dieu est toujours à côté des, véridiques. Mhm. Le monsieur, il a dit, j'ai trouvé mon frère. Il dit, est-ce qu'on l'a torturé Il est blessé. Il dit, on n'a pas regardé. On a vu sa tête seulement et son visage, mais il était rempli de, sable. Mais le sable, ça vient d'où De la mer ou de la mort <laughs> <laughs> lui, il s'est démenti, il s'est démenti lui-même. Non, non, non. Ah, D'abord, je, t'envoie ce que son grand frère a dit. Et puis il dit, donc, on doit savoir que c'est comme ça, nous maintenant, on va l'enterrer, ils n'ont qu'à nous le donner. mais écoutez, même, même, même, actuellement, le Sénégal est arrivé à, tu peux même tu peux, même tuer ton frère et tu prends l'argent pour couvrir le, meurtrier. On est arrivé à ce stade-là au Sénégal. Et ça, c'est très grave. Un État corrompu, un État menteur. Moi, je me demande, est-ce que le commissaire de police qui est sorti hier, lorsqu'il est rentré chez, lui, est-ce que sa femme a accepté de coucher avec lui Parce qu'il a fait un mensonge, comment dire, c'est un, mensonge flagrant devant tout le monde. Tu prends des images de ses énergies, et tu, et, dis que c'est pour l'opposition. Alors qu'il y a un film complet avec ces nerf-là qui tire sur les gens. <laughs> mais non, mais, je, le, le, commissaire, le commissaire qui parlait hier, là, vraiment, Sénégal, Macky il les a amenés dans, dans, dans une situation où ils n'ont plus de dignité, ils n'ont plus d'honneur. C'est des, des, animaux. C'est des animaux. Ce ne sont pas des, des, des cadres, ça, c'est des animaux. C'est des animaux. Si Barthélémy Diaz part jusqu'à vendre sa dignité, Barthélémy Diaz qu'on connaissait, s'il vend sa dignité et son honneur, c'est parce que Macky sait qu'il a affaire à des animaux, il n'a pas affaire à des personnes. Et il faut que les gens arrêtent. Macky Sall continue à arrêter les gens, à tuer les gens, et vous vous appelez à, une marche pacifique. Mais quelle pacifique Mais vous mais vous, vous, vous, insultez même les morts là qui sont, les, jeunes qui sont morts là, vous les insultez. C'est insulter la mémoire de nos, de nos jeunes qui sont tombés sur le champ de bataille. Mais vraiment, comment vous parlez de truc Et puis, les plus grands corrompus, les plus grands corrompus, certains marabouts, certains juges, certains avocats, certains journalistes, quand ils parlent ici, on demande la paix dans le pays. Toute personne qui dit on demande la paix dans un pays, il faut savoir que tu es un hypocrite. Parce que vous connaissez où se trouve la paix. On ne peut pas demander quelque chose. On sait, tu sais que, tu sais que, tu sais, toi, tu ta télévision est dans ta salle. D'abord, tu ne vas pas demander où est ma télé. Oui. Mais il faut qu'il arrive cette hypocrisie-là. Mais le monsieur, il tue et vous continuez à dire vous allez dialoguer avec lui. Qu'est-ce qu'elle a fait elle, a pris la journaliste là, hier là, Ndaïnag là. Mhm. Elle a arrêté. pourquoi Chaque jour, Arrêté hein? pourquoi, Ndaïnag Pourquoi Oui, il a dit qu'il a arrêté parce qu'il a appelé à, l'insurrection. <laughs> Une femme, journaliste. Une femme journaliste. Hein? appelé à l'insurrection. Et ces imbéciles qui tuent quoi Les Sénégalais, qu'est-ce qu'ils ont fait elle elle, là-bas, elle gardé la vie. Hmm. Personne n'a parlé. Les journalistes n'ont pas parlé. Ce monsieur, le monsieur sème la terreur. Mais sachez que la terreur que sème Macky ce qu'on appelle la terreur de la peur. C'est la terreur de la peur qu'il est en train de faire. Hmm. Il a peur et il est en train de savoir comment il va sortir. Comment il va s'en sortir Parce qu'il sait qu'il est rentré. Si Ousmane Sonko actuellement, il a, il a, séquestré Ousmane Sonko. D'abord. Hein? Mais Macky est séquestré parce qu'il ne voit pas cela lui. Lui aussi, il est séquestré maintenant. Il ne sort pas la journée. <laughs> il est parti à Touba à 22h. Oui, lui, en il est hein. séquestré. Il est parti à Touba à pleine nuit. Hein. je vous dis que lui a séquestré Ousmane, mais lui, il est séquestré. Et, eh, eh, la vidéo, la vidéo que tu viens de mettre là avec les armes là, ça montre que les Sénégalais n'attendent rien de l'armée. On n'a plus une armée. Une armée qui regarde des armes rentrées qui ne sont pas commandées par le ministère de la Défense. Vraiment. Des munitions qui ne sont pas, qui ne sont pas numérotées, répertoriées au niveau des forces de défense. Mais quand même, les Sénégalais, aujourd'hui, ne doivent pas dormir. Ils doivent sortir tous, aller rentrer dans le palais. Parce qu'il y, a plus de pays. Hein. Il y a problème dans l'armée. Hein. Il faut réformer notre armée là. Parce que c'est devenu une, euh, ça risque de devenir une armée de pourriture là. Non, non, non c'est pas une armée, je te dis. Avec la, avec, avec la vidéo que j'ai vue, que tu as montrée, il n'y a plus une armée. Comment on peut payer Comment des armes vous Des armes à l'absence du ministère des Forces de Défense. Putain. Non, je dis que comment des, armes rentrent alors que le ministère, de, de la Défense et le chef d'état-major suprême des armées ne sont pas au courant qu'il y a des armes qui sont rentrées dans le pays. c'est C'est les politiciens qui, font rentrer les armes, quoi. Même la drogue, c'est eux, hein. La drogue, là, c'est eux, les ballons de la drogue. N'oublie pas que le l'agent de, de, de, français, là, assassiné à Dakar. Les Sénégalais doivent se réveiller d'abord. Moi, aujourd'hui, je vous ai donné tout ça. J'ai averti les L'énergie. Les nervis, Macky va vous tuer après. Parce que vous ne serez pas le témoin de ces massacres qu'il vous a recommandé de faire, Il ne faut pas que vous soyez demain après-demain derrière pour, pour, pour, pour, témoigner. Il va vous tuer. Donc, préparez-vous. OK. Et là. Et j'aurais encore un, autre message à passer aux Sénégalais. Mm-hmm. Il faut savoir que actuellement, le, Sénégal s'est trouvé dans une situation, ce n'est plus un problème de Ousmane Sonko et de Macky Sall. C'est un problème de, l'État du Sénégal avec le peuple sénégalais. Sachez bien que le problème s'est détourné, c'est plus fort qu'Ousmane Sonko maintenant c'est entre le peuple sénégalais et Macky Sall. Et moi, je donne les stratégies, les jeunes pour résister. Il faut résister. Et comment on résiste On résiste parce qu'on appelle, bon, toi tu connais, es militaire, parce qu'on appelle la, guerre, la guérilla urbaine. Il faut qu'on installe la guérilla urbaine au Sénégal. Qu'est-ce que cela veut dire pour les jeunes qui m'écoutent la guérilla urbaine, vous n'allez pas en contact avec les policiers. Vous allez vous regrouper, vous allez viser au champ, vous allez y viser Total, vous vous préparez et d'un coup vous les brûlez et vous disparaissez. Est-ce que je vous fais bien comprendre d'abord Oui. Vous brûlez et vous partez. Il ne faut pas aller en contact avec les policiers. Il faut le faire la nuit. Surtout de faire la nuit. Prenez un cible le matin, parlez entre vous, la nuit, deux h 3 heures du matin, mettez le feu sur la station, ou bien sur Orange, ou bien sur, un immeuble qui appartient à un membre de l'État, vous les brûlez et vous retournez chez vous. Ça, vous le faites trois jours, et le quatrième jour, vous sortez maintenant faire un corps à avec les politiques comme vous l'aviez fait la première fois. Donc, trois nuits de guérilla urbaine, trois jours de guérilla urbaine, un jour de, euh, de, de, face à face. Je bagarre avec eux, avec les forces de l'ordre. Et c'est comme ça que Macky va quitter le pouvoir euh, euh, d'abord. C'est la seule solution. Merci, Père. C'est la seule solution. Merci. Voilà. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà. Donc, je crois que nos amis donc, sont servis. Et désormais, maintenant, nous allons nous présenter sur la langue de Molière, parler en français, et puis revenir en Wolof, transiter en Mandin et en Jola. Et eh bien voilà. Donc, euh, merci beaucoup. Alors, donc, li ma kon gis gis vous savez, yi nga Macky Sall la jënd euh, journaliste ñu nekk ca bitim réew jëndee ko euh, ay ay contrat yu ñu jox benn nigérien boo xam ne moom itam bandi la moom la Macky jox euh, marché bi mu dem jëndi ay arme fetal fetal yooyu ngeen gis yan yoon ci 45 milliards yi ñu sàcc fii te armée yëgul ministère des forces armées yëgul ñu jaar ci suuf dem jënd à fetal yi donc palais bi présidence moo jënd fetal yi mooy facture yooyu ñu leen tegal noonu donc pour wala ne nek ni Antoine Diome fen kilifa policiers yi c'est comme procureur Serigne Bassirou Gueye bu jëne def conférence de point de presse bobu muy rek ci sedd bi muy di ok euh, Abdou Karim procureur pareil euh, keneen ki tamit benen benen pareil donc nous, nous nous la police euh, euh, Antoine Diom fen parce que yàgg naa leen wax nee naa leen du ji parce que bu fekkee kii yore réew mi sa fenkat la du wax dëgg ci top, di quoi donc parce que fen nañu réew ci ay complot donc sénégalais xam ko bañ xam bañ ko la donc di nga jóg taxaw wax képp kuy wax dëgg di nga jóg taxaw xeex wax dëgg xale yi xeex nii xeexuñu pour Ousmane Sonko xeexuñu pour dañuy xeex pour Sénégal ak Sénégal ñun ñi sonn yëpp dañuy sonn pour Sénégal njëriñ bi ñun ñëpp ñoo koy jël ñoo koy fekkee ñun sax amaana duñu fekkee njëriñ bi parce que ñun jeexal nañu ba pare benn tànk baa ngi ci bàmmeel bi quoi te fa ñu jëm nii direct ci bàmmeel bi amul arrière de kon ndaw ñi la ñuy xeexal suñu ndaw yéen jeunesse bi la ñuy xeexal ak suñu doom yi ak suñu sët yi suñu jarbaat donc combat bi dañ ko war a continuer amul arrêté il faut ñu xoolaat ay cible xool naka la ñuy préparer suñu combat de déclenché ko deuxième partie bi ñu dem ci bokk ñu ci ñi nga xam ne ay pacifique parce que ki fi nekk xamul pacifique ku fi nekk xamul donc euh, comme ni ko <laughs> Omaro xaw ma Adamo Adamo Adamo donc dama gis euh, euh, vidéo boobu dama reebe sonn quoi mu ne mu ne Macky xamul xam li nga xamul euh, pacifique bi ngeen wax da nga koy dóor pes mu ne ko da ngay dóor pes mu tël mu fël la Grand Yoff nga tël ko mu fël la jaax aw fan ak fan fël la extraordinaire donc sacré Adamo lii mooy li nga xam ne moo xew senegal te journaliste di tëj te journaliste di tëj ah lu ne mu nekk mu def ci donc fi mu ne nii loolu la bëgg a te ñoom ñi When smoking gives you COPD, you learn to lie a little bit. You make up excuses like, I have to get my keys. You guys go on. Anything so you can walk at your own pace. I used to do that all the time. Those lies don't work anymore. My tip is the worst lies are the lies you tell yourself. Like smoking isn't that dangerous. You can quit. For free help, text quit now to 333 888. ngi waajal pour xaar tabaski la ñu bëgg pour sénégalais bu ñu jublee ci tabaski ñu yoot dem téye Ousmane jénnee Ousmane Sonko ñoom loolu la ñu yàkkamti koi mais ñi ngi leen ni xaar xamal leen ni ñun ñun tabaski ñu te bu ñu sàgganee euh, euh, tabaski du am euh, parce que bu ñu sàgganee tabaski du am mhm. parce que malien malien malien dinañ leen dànkaafu de xar wala dugg fii de waaw uh-huh. mm-hmm. alors donc euh, xaar leen ma ma jël euh, dellu si am na ku ma ma ne ma woo ko daanaka la moom ñu xam quoi mm-hmm. yàlla waaw Mm-hmm. Okay. Well, uh, uh, uh-huh. Tu vas? Mm-hmm. waaw da ngay gaaw tuuti nag balaa auditeurs yi wàcc quoi ñu ngi ci ligne bi mag si live bi waaw. ah. Hum. Hum. Ok. Wow. Okay. Mm-hmm. Hum. Uau. Uau. Uhum. Uhum. Uau. Uhum. Governo civil. Uau, Thank you. Whether you're breaking a sweat or breaking the laws of gravity, Cliff Bar is the ultimate energy bar, purposefully crafted with a blend of protein, fat, and carbs. Because the more good you put in, the more great you get out. Ok. D'accord. Voilà. Alors, donc, dañuy continuer suñu combat bi euh, li ma leen di wax ni ngeen partagé ko jënd vidéo ak kër yi ngeen partagé ko gaañi euh, moo tax gis ngeen ñii naan dañuy ne pacifique ay marche pacifique nous ils rien compris xam leen dara Macky Sall Macky Sall mu ngi wut di leen nelawal gis nga sama extraterrestre yi ñoo ay barke nabil Moustapha extraterrestre yi ñoo ay gis nga yéen Pastef Pastef yéen ngeen ne doo leen jënd xeex responsable Pastef yi doo leen jënd xeex yéen patriotes yi jën jënd xeex ak militant Pastef yi ñooy xeex ak patriote ak bañkat yi Macky Sall comme dossier complot bi bu Adji Sarr bi yàqu na justice bi setal na Ousmane Sonko Macky Sall ak APR ñi ngi monter dossier terroriste ni fi may wax ne ak ni actuellement ñom ñi ngi ci dossier terrorisme mom lañu nek di monter ni pour ngeen xam ko ñom ñi ngi créer dossier bu bees terrorisme pour wa PASTEF lañu arrêter responsable PASTEF yépp dirigeant yi lañu arrêter. Les ñu pour arrêter Ousmane Sonko mais cette fois-ci dossier terrorisme le nidienne, terrorisme pour une xam quoi au moment où je vous parle là qui live Macky Sall il veut accuser le président Ousmane Sonko de terrorisme ils sont en train de monter un dossier de terrorisme contre Pastef et contre le président de Pastef c'est le contre le président Ousmane Sonko Macky Sall ça ne passera pas ce dossier bi monté. monter. Bahoul, Doudem, dem du jàll bul sonal sa yenn APR bu sonal ne vous fatiguez pas fi dossier terroriste bu amé fi yenn terroriste le premier terroriste c'est Macky c'est Macky qui terrorise le peuple c'est Macky qui tue les Sénégalais votre dossier que vous êtes en train de monter là contre euh, des honnêtes citoyens là ça va vous retourner contre vous parce que le dossier de terrorisme là ça ne marchera pas au Sénégal et l'opinion internationale a vu tous les preuves. Nous avons déjà une plainte à la CPI contre Macky Sall, l'assassinat de tous ses citoyens. Et Macky Sall ne s'arrête pas là. Chers Africains, je m'adresse à l'international. Je m'adresse aux Africains. Je m'adresse à la CDAO. Mais je m'adresse à l'Union africaine. Vous, cette organisation pourrie, corrompue des chefs d'État corrompus la pourris, qui sont à la, à la sorte de la France, nous vous avertissons ici. Fermez vos gueules si vous n'êtes pas capable de dire la vérité. Si vous n'avez pas, vous pas des couilles dans votre pantalon, si vous n'êtes pas des hommes, disparaissez et fermez vos gueules. Et laissez-nous tranquilles entre Sénégalais. On va régler notre problème. On s'en fout. Vous n'êtes plus crédibles devant nous. Et je reviens et je m'adresse à la France. Il n'y a pas de terroristes au Sénégal. Il n'y a pas de terroristes au Sénégal. S'il y a des terroristes, c'est la France qui forme des terroristes et qui les finance. C'est la France qui a éclaté le Sahel. Tous les terroristes parachutés au Mali, c'est à cause de la France. Donc cette France-là, vos, dossiers de terrorisme ne marchent pas au Sénégal. Le Sénégal n'est pas. C'est un pays qui n'est pas comme les autres pays. Macky Sall cherche à s'enfoncer. Nous allons le trouver dedans. C'est pour cela, ceux qui veulent dire que marche pacifique, vous vous trompez, F24. Pendant que vous êtes là, oui, marche pacifique, marche pacifique, Macky Sall est en train de monter un autre dossier terroriste contre Ousmane Sonko et Pastef. Heading on a family trip? Nah. Sorry, son. Prices are crazy. Aw. Use Priceline. They have package deals no one else has. We can do it. Go to your happy price, Priceline. ¿Están pasando pa? Ça ne va pas passer. Oui, chaque dossier que Macky Sall monte, ça avoue à l'échec. Tous vos plans sont avoués à l'échec. Parce qu'on n'acceptera pas que pour vos intérêts crypto-personnels, vous sacrifiez l'avenir de tout un peuple, d'un continent. Et nous, nous, allons, nous ferons face avec vous. Lila Amlimar Sénégalais, information Bigno Legni. Nous avons un dossier. Nous avons Macky Makissal, day jëm di len nelawal ay dem Touba Touba dem mais l'homme faut jëlé Macky déception le jëlé Touba ci lu leer information bu wóor sëñ Mountakha lu mu ko wax lu leer la 2021 et un bañ la dubee bi nga dugg ci table yi fi fi nga ma daw ci fi ci man ma jóg ñaan opposition mu nangu yow nga ne waaw ba pare nga dem doxal li ngay doxal kon dellul nga dem liggante sa problème lii lañ tontu Macky Sall Touba bo tax Macky Sall ragul source bu leer nag li lañu li la señ mu tagal tontu Macky Sall keneen ku leen def ko wax leneen day fet lañu ko wax lu leer la neena ko yow do kuy jëflanteel ak kilifa yow Macky Sall yow do kuy jëflanteel ak kilifa yow Macky Sall yow Macky Sall yow da ngay tax yow da ngay yablu kilifa li la ko mu taga wax ne ko la nga dem sa yoon duma ci dugg tay duma ci dugg ëlëk demal nga régler sa problème Macky Sall ci jamono guddi mu toll ni mi ngi mi ngi monter dossier terrorisme contre Ousmane Sonko ak Pastef mais parce que objectif moom dafa bëgg a cadre Pastef mais pas pare mu Ousmane mais ni ngi xamal Macky Sall Ousmane du Karim Ousmane du Khalifa Sall gis ngeen dossier terroriste bi ngeen monté nii wallaahi di ngeen di rendi seen loxo lay natch. booy ba nga teg ko ci suuf dossier terroriste bi ngeen nek di monter ni fi may wax ni yéen a ngi tabax yéen ngi dossier yi a ngi ci dossier terrorisme yéen yéen père APR yéen y a ngi togg le dossier terroriste comme dossier complot échoué na y a ngi ci dossier terroriste Moi, Ousmane Sonko de négocier avec quelqu'un. Pour recevoir le kenn wax naa la pour recevoir Ken. n'écoute personne Ousmane un F24 a un naan ay marche pacifique Mars sur le pacifique Makissal, il dañ ko jekku mu ngi wut fan lay pour nous préparer pour le terrorisme. Macky il mu ngi monter dossier terroriste contre Pasteur contre Ousmane Sonko y a un pasteur, responsable politique passif, ñi bañ génn doo ni génn accompagner xale ñi xeex y a ngi ne pat danañ leen téye un à un sur le leen de doflee il va vous arrêter un à un mu décapiter dossier terroriste la bëgg a jëlee ñëw ko Macky Sall pour ngeen xam ko Juan Branco il sera informé et il va saisir la Cour pénale internationale et nous allons, il va déposer, informer les grandes institutions. Il n'y a pas de terroristes au Sénégal. S'il y a un État terroriste, c'est Macky Sall. Deuxièmement, troisième point, les nervires là, il y a nerviri. Vous avez préparé. Si vous avez nga yan nervi laay waxal de dama bëgg déglu ma bu baax li ma leen wax yan nervi ku ci nekk ci yéen ku ci amul doole demal nga jënd juróom-ñaari mètre perekaan nga pare sa bopp def leen seen testament oui allô Allô waaw maa ngi direct hein? ah. d'accord mais je voudrais je vous demande qu'est-ce qu'on attend actuellement qu'est-ce qu'on attend. waaw. Hein? Comme quoi Pourquoi on baisse les bras Mais on non avancer, on, va, on doit avancer. Oui, mais, mais, mais, il y a des terrain. Non, mais attends, il y a des terrain. Nous, nous continuons sur le ne sais pas, nous, nous, on continue notre boulot. My boy. Man, la ah, question. En tout cas, euh, euh, euh, cette question vous concerne Non, moi, moi j'ai entendu quelqu'un commencer à dire qu'on va faire une rassemblement. Euh, franchement, va euh, on va pas faire rien, on va aller, non, à la place de l'Olympique. Mané, Mané. Hein, tout le monde sort. Ah moi, je ne suis pas un politicien, quoi. Moi, je suis un combattant, quoi. Ah, les politiciens n'ont qu'à refaire les politiques là-bas. Nous, les politiques, ce n'est pas notre problème. OK? Ah, tu sais bien que euh, si on baisse les bras là, Macky le gars là, Billahi, Wallahi, si actuellement il est à genoux, quand il se lève, il va faire une contact il va écraser tout le monde. Tout le ah. monde. Ah, mais... C'est un gars. non, il va, non, ce qu'il prépare actuellement là, si vous le savez, on ne va pas attendre rien de qui. Non, mais... Nous devons continuer notre combat. Ici, il n'y a pas à attendre, c'est vous, mon frère, c'est vous qui, qui, êtes sur le terrain, c'est vous qui attendez. Nous, on est en train de faire notre boulot. De... Non, attends quoi Ok Après, voilà. Je dois, parler, je dois parler avec toi est sur Merci, ok, après. Ok après, après, le live. Après, je vous rappelle. Ok, merci. Ah, après, je vous rappelle. Merci. Alors, yan nervir yi Macky Sall ku nervir ñu jox la nga nga Ñom ñu jox la sandwich ñom ñu jox leen ngeen lek ngeen nan kër gi ñu jël nonu di leen fa togal di leen defar ku ci demal nga wuti juróom-ñaari mètre perekaan nga teg te nga miraas sa bopp parce que dañ leen empoisonné Macky Sall poisonné nañ leen lekk yi ngeen lekk noonu dañ leen a empoisonné yéen nervi laay waxal daf leen empoisonné Macky Sall posene nañ leen parce que li tax Macky Sall poisonné leen nee na dafa am dossier CPI nee na am na dossier CPI te tubaab témoin lay témoin la soxla témoignage légui témoins du bay ngeen parce que dafa di liquider nervir yi dafa di liquider naka di liquider moy dafa be information bi dafa pour ngeen xam quoi déjà amna am nañu problème ci ñoom dem nañu hôpital wax nañ leen ni dañ leen a empoisonné donc képp ku nekk nervir te nga daan jël fetal dem na da ngay ànd di tiire ak Macky Sall di tiire nit ñi jox boo lekkee lekk nga poson waaw li ma leen wax lu leer la waaw li ma leen wax lu leer la léegi ñetti information yi mo fi ñëw bu njëkk monté dossier euh, monté dossier terroriste contre Ousmane Ousmane Sonko ñaarel bi euh ba mu Touba ko neex dañ ko mettre les points sur les i bi nervir yi yi mu utiliser noonu te ñi teg leen ci kër di leen togal di lekk ñom ñi lekk dañ leen a poisonné empoisonné dañ leen a empoisonné yéen waaw parce que nee du leen bàyyi ngeen ngeen dund quoi parce que mom amna dossier bu nekk pays pour ngeen xamé ko noonu day ngeen bax li ma leen wax donc képp ku nga xamné ne yéen a nekkoon ak jël fétali di tirer ci sénégalais

parce que man numéro bu may laay fee di mu ngi noonu foofu est-ce que da ngeen baax li ma la képp ku bokk ci nervi rek te nga lek ñu jox la chandis ya xam ndox wala wala jus wala leneen nga def poisonné nañ la aw lek nga am poisson waaw poisonné nañ leen donc il faut ngeen xam lolu donc li moy li nga xamne euh moy li li li Macky Sall di préparé euh, dossier bu mu bëgg a monter contre Pastef moom Macky Sall parce que jéem na fexe Ousmane négocier pour jëndee Ousmane exiler ko Ousmane ne ko duma dem dem na ci Seigne Mountaga di wuti ndimbal Seigne Mountaga ne ko du fi mu nañu monter dossier euh, euh, terroriste contre Pastef ban de ce terrorisme fi am ban dossier terroriste du jàll du jàll du jàll Macky Sall sa dossier bobu sa tapalé bobu du dem fi li li arranger mi moy nga wacc réew mi te di nga wallahi di nga wacc réew parce que da nga jeexal parce que yalla moko ko quoi tu vas partir ay dossier terroriste yene yéenay terroriste yene sàcc yéen a rey sénégalais yi yéen complot sénégalais yi yéen nangu alal réew mi suufu béykat yi yéen a arrêté nit ñi di tëj li ngay def nii da ngay gën a garaawal sa bopp rek da ngay gën a yokk euh, euh, euh, xar mi karaw rek parce que munoo fi wax benn dossier ba sénégalais gëm sénégalais xam nañu ni yow yow fenkat nga sa régime bi fenkat yéen ay fenkat ngeen sénégalais xam nañ ko ba pare opinion internationale bi xam nañu ay fenkat ngeen. mu len fi wax wax fi be mu dugg ci bop sénégalais parce que ku téy réew ñaari at ak ay wèr di Il di a di di yoré justice yoré police yoré lépp ngay fen di jiñ nit ki viol dem ba pandaw ga nga ne ko deful dara sénégalais même ñi àndoon ak yo ci APR sax dañ laa gedd bëggatuñu la parce que sen jikko mo salté yow sénégalais ñoo doyal ci yow munoo fi ubbi do même dossier Guinée bo fi monté Sénégal du le gëm ay da ngay fen yow ak say ministre ak say justice da ngay ni fen yeneen terroristes yi yeneen yi parce que armi yi ngeen jënd yépp facture yaa ngi fi da ngeen fa ne Juan Branco du jot li wan Branco jot na information yëpp CPI dinañ ko jot yépp présidence amul droit jënd fetal fetal yi ngeen jënd ak 45 milliards yi ngeen détourné

sénégalais dofuñu guddi gi moom ngeen ci moom la ñu nekk wu yàllu waaw Mm. Euh, chers Africains, panélistes euh, africains, africanistes, <laughs> ceux qui sont sur le plan, ceux qui sont à l'international, après l'échec du dossier de complot de viol blanchi par la justice Faisal, de la justice de la dynastie Faisal, après avoir tenu le pays en haleine, changé pendant deux ans et quelques mois d'un dossier de faux viols et de menaces de mort contre le leader de l'opposition qui est capable de battre Macky Sall, même s'il est candidat, même s'il n'a pas candidat, il force, il devient candidat, il est capable de le battre. Sa justice de sa dynastie Faisal a blanchi Ousmane Sonko d'accusations de viol et de crimes. Sachant que ils ont perdu le combat de l'opinion. Tous les Sénégalais savent que c'est un régime pourri, corrompu, un régime mensongère. Un régime qui tue les citoyens sénégalais, qui assassine, qui pille l'économie de ce pays. Alors, devant l'incompétence de convaincre les Sénégalais, dans le cadre du développement du Sénégal, continue dans sa stratégie mensongère. Au moment où je fais ce direct panafricaniste, le dictateur Macky et son régime pourri, corrompu, sont en train de monter un autre dossier de terroristes contre le parti de PASTEF et contre son président Ousmane Sonko, au moment où je vous parle. Ils sont en train de concréter un dossier, de monter un dossier d'accusation de terrorisme contre l'opposition, le patron de l'opposition, le chef de l'opposition, en l'occurrence le président Ousmane Sonko et son parti PASTEF. Alors, je vous informe l'opinion nationale et internationale. Je vous informe, vous, qui êtes à la CDAO, je vous informe, vous, l'Union africaine, pour attirer votre attention sur encore une autre forfaiture, un autre complot qui est en train d'être ourdi par ce dictateur, cet apprenti dictateur pourri là, Makissal. Un criminel à la tête du Sénégal, un arriviste, un incompétent un assoiffé du pouvoir, quelqu'un qui a la gourmandise du pouvoir, quelqu'un qui pense que le Sénégal est devenu un royaume, mais pas une république, pour s'accrocher, qui confond sa poche et la poche de l'État. Toute sa famille est devenue milliardaire, ses beaux-frères, ses cousins, ses enfants. Même son chien est devenu milliardaire. Et il a fini par transformer notre police républicaine et notre gendarmerie républicaine à une gendarmerie de la dynastie Faisal et une police de la dynastie Faisal qui sont là pour exécuter et faire le sale boulot pour lui. C'est cette police, c'est cette gendarmerie qui traque les Sénégalais, qui tue, qui assassine avec les nervures qu'il a empoisonnés. Il a empoisonné ces nervures. Tous ces nervures que vous voyez qui portent les armes là, qui tirent sur des Sénégalais comme des lapins accompagnés, protégés par la police, ils sont déjà empoisonnés. Parce que tout simplement, Macky Sall a un dossier qui l'attend à la CPI. Et d'après lui, il dit qu'il fallait éliminer ces nervures, les empoisonner, les terminer. S'ils finissent le boulot, il faut les empoisonner pour faire disparaître les témoignages. Parce qu'il dit que euh, la CPI, les Blancs, ils se, mis, misent beaucoup pour, sur des témoins. Alors, s'il n'y a pas de témoignages, alors, ils pensent que lui, il va s'échapper à la CPI. Et ils ne savent pas que les gens, les images parlent, les dossiers sont là. Macky Sall ne peut pas s'échapper. Parce que toutes les preuves sont réunies. Les 45 milliards détournés. C'est ce qui a fait l'objet d'Assa, de ces armes que vous entendez. Aujourd'hui, Macky Sall est dans un désarroi total. Alors, il est en train de monter un autre complot, un dossier de terrorisme pour accuser le chef de l'opposition, le président Ousmane Sonko, de terrorisme et de son parti. Et qu'est-ce qu'ils veulent Il va arrêter tous les cadres de PASTEF, les emprisonner, déclencher ce dossier de complot de terrorisme pour chercher à dissoudre PASTEF. Mais PASTEF ne sera pas dissoudre. Il n'arrivera jamais à ses fins. Parce que tout simplement, c'est Dieu qui a fini le règne de Macky Sall. Et les Sénégalais ont découvert qui est Macky Sall avec ce régime-là. Voilà l'information que je voudrais partager avec vous. OK Donc, euh, même les albinos sont égorgés. Le jour du procès, le jour du procès, Ils ont égorgé un, un, albino a été tué. La tête carrément détachée du corps et la tête enterrée à Dakar. Et c'est ça. Ils sont toujours dans le fétichisme. Croyant qu'ils peuvent neutraliser les Sénégalais pour qu'une fois que qu'ils s'attaquent au président Ousmane Sonko, que les Sénégalais puissent être tranquilles, mais hélas, quelle surprise. Ils ont échoué et ils vont continuer à échouer. Donc, chers panafricanistes, préparez-vous à recevoir un autre <laughs> dossier mascarade d'accusation de terrorisme. Voilà, ils sont en train de concréter, on les attend. Venez. Nous avons un dossier terroriste, vous le de nous avons de Nous tëgg leen un dossier terroriste bobu ngeen dugal ci Pastef dugal ci responsable Pastef yëpp dugal ci Ousmane Sonko ngeen ñoo fekk ñu fi ñu waaw dara du wallahi ci jaar le combat continue donc da ngeen ko xam quoi sénégalais yi mu ngi tëgg dossier parce que dëgg naa ne mu ngi mer fu mu ne dafa mer parce que mu ngi suivre live bi dafa mer fu mu ne nii quoi parce que naka lay man naka laa def be xam nga moom moom c'est un c'est un crétin quoi moom rastaman la may wooyee rastaman c'est un crétin quoi moom rastaman la may wooyee quoi ouais waaye boo xamoon philosophie rasta. Euh, bu dee rassemblement rek rek rek fetal du am ci àdduna bombe du am arme du am crime du am nature bi rek la paix peace and love voilà léegi donc léegi jënd leen seen dossier terroriste bi ngeen di tëgg noonu ngeen ñëw mais nag li ñu am pour wax la mooy <laughs> defaguñu dara de mais karaw Ousmane karawam laa wax ne karawam benn karawam yow Macky Sall ngeen laal ko benn barke salaatul faat benn karawam ngeen laal ko bu keroog ngeen waaru wallaay bu keroog ngeen jombi na ko sénégalais yëpp xam noonu ngeen préparé ko dossier accusation terroriste ñu ngi koy togg ñoom ñu ngi koy monté parewuñu bu yeboo nga teg ko ci suuf du jàll te yenn magistrat yi yéen ñi Macky Sall di jël di leen defloo ay wax ay dof yi salté ju gis li xew ci senegal lii lu leer la Macky Sall day daanu du fi toog te ku ci nekk nga jël sa responsabilité nag Macky Sall day daanu du fi toog de dañu bëgg pour mu leer nañ ci seen bopp loolu laa am lu may wax yenn yenn procureur corrompu muy jël di defloo ay liggéeyu salté El Hadji Issa Ndiaye takk na yaa ko de assumé mais nag doo leen rëcc su ma leen ko waxee rek ngeen gëm ko li ma leen wax ni takk ko galaaj doo leen rëcc ku yaakaar ne da ngay def li nga rëcc nax nga seen bopp doo leen rëcc de parce que ki ngeen ko amee affaire la ngi xaar tabaski bi préparation tabaski ngeen bëgg ne pour ci plan pour ngeen ñoo jël parce que sénégalais ku ci ngi tabaski tabaski du am Sénégal Fi kenn du fi topoto tabaski fii ñun ñëpp ñu ngi fi ñun tabaski suñu yoon nekkul ci tabaski pour muy leer kon partager le live ngeen dagg YouTube Telegram fu ne ñoom dossier terroriste <laughs> xam ngeen bu assemblée nationale seen loi bu bon bu ñu ñu exécuter on vous attend voilà gagné donc euh, merci ñu joxante rendez-vous souvent. inshallah affaire à suivre dossier terroriste bombe. affaire à suivre empoisonner une ñu empoisonné A à suivre. ñaari dossiers bay bàyyi leen ci xel nervis dinañ commencé dee comme ay weñ